Madame, Monsieur, bonjour. Très ravie de vous retrouver sur votre télévision nationale pour cette édition spéciale consacrée à la prestation de serment et l'installation du président élu Basiro Diomaye Diakhar Faye. Nous serons en direct du SICA, du Centre des Expositions, où se déroule l'événement, mais également au Palais de la République. Avec moi sur ce plateau, avec beaucoup de plaisir, Mama Moussagnon, Mama Manglé maa ngi lay fay euh, Adja yama Dramé di nuyu di sante ñi nga xam ne top télévision nationale tay nak euh, moy tay tay moy le 2 avril 2024 xam ngeen mooy bis bi ñu war a teg di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci bop réew mi mi ngi xewé nak si kat. inshallah allah. jërëjëf Mama également euh, sur ce plateau avec nous Oumou Kalsoum Sall journaliste Oumou bonjour bienvenue sur ce plateau. Bonjour euh, Mariam, bonjour Mama, bonjour à notre invité aussi et à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en cette matinée du 2 avril. Euh, c'est avec beaucoup de plaisir aussi que je, que je partage ce plateau avec vous. Merci Oumou Kalsoum. Un invité nous accompagne également ce matin. Il s'agit de LH Ibrahim historien, auteur de l'Histoire générale du Sénégal. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Dramé. Bonjour, bonjour, Maman Moussa. Bonjour, bonjour. Madame Moussa. Je suis vraiment heureux de venir participer à cet événement euh, historique puisqu'il s'agit donc de euh, l'installation du cinquième président de la République du Sénégal. Vous l'avez donc compris, une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal ce matin avec l'installation du président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc nous di tout au long de cette journée bi journée bu du Sénégal Mama waaw ah, am nañu mbégte loolu ànd ak euh, ñi nga xam ne ñooy topp télévision nationale wax naa ko léegi 2 avril 2024 euh, day nekk ci histoire loo xam ni daanaka kenn dootu ko fàtte ci biir euh, Sénégal ndax xam nga bu ñox lu mel ni 4 avril 1960 ay date la repère waaye 2 avril mille 2024 bi it dina ko nekk loolu moo waral sax ñu ànd ak suñu doyen monsieur Ndaw mu ñëw ànd ak ñun ci wàllu fàttaliku ci histoire ndax dina am solo lool. ma bàyyi ko mu nuyoo mu wax ñu li nga xame ne moo jëm ci wàllu 2 avril 2024 bii nga xam ne tey jii dugg na ci taarix ci histoire du Sénégal. waaw histoire du Sénégal mën nañu wax ne euh, constitution bi mooy nekk repère bi repère bi moo di lan c'est-à-dire que bi ñu amee constitution ci lañ soog a dëgg-dëgg mun na wax ne ñoom moom suñu bopp. constitution bi njëkk 24 janvier 1959 la. Mhm. Mon na noo ni constitution Mamadou Dia parce que 59 euh, 59 ba 60 ba août le le dox nous bokk kooku fédération du Mali bi amé indépendance na génn fédération du Mali que nous ni Le euh, président Senghor nous ngi ko le 5 septembre 1960 mais le congrès bi moo c'est-à-dire assemblée nationale élargie aux euh, représentants des assemblées territoriales régionales pardon ak certaines municipalités ñoo ci bokk ñu fal président Senghor donc avons sa prestation de serment pourquoi parce que amaguñ won cour suprême ñaari institution rek amone qui ci jamono boobu assemblée ak gouvernement bon biñ ko falé lañ def ñu def constitution d'année. Euh, les institutions de la république moy président de la république assemblée ak gouvernement donc nous la démé won bi nga xamee nag dawal nañ ba 1981 Abdou Diouf daa saint euh, wuutu Senghor ñu jox ko mu nekk président de la République Nous sommes le président de la République prestation de serment nous mu fait ko de justice parce que cour suprême la demande. Autant que Mbaye sommes président président du cour suprême donc nous dem prêté prêter serment après nous sommes ba l'an 2000 mu nekk le président Abdoulaye Wade mhm. président Abdoulaye Wade moom mu ngi prêter serment fille ci stade euh, Demba enfin Lamine Léopold euh, Sédar Senghor waaw mhm. stade de l'amitié mhm. foofu la défé donc mu euh événement bu mag aussi parce que ñu bari féké nañ ko ñentel bi nak moy président Macky Sall mom King le défé won woon euh, prestation serment foofu donc dañ fa defoon ben tante bu mag ñeu donc prestation serment donc c'était le 2 avril pourquoi le 2 avril mhm. parce que moy nek bëss bi nga xamné mandat qui nga xamné falon nañ ko ci lay à midi c'est très important. heure bi c'est très important midi. parce que amna ñu bari dañ japp minuit. non non non c'est à midi. Mhm. bu aux États-Unis 20 janvier à midi. Mhm. c'est important. Mhm. bon ñi doon wax ay 3 avril etc. wax donc bés bi ak heure bi dafa so motax bi ma ñu RTS à partir de 11 h a commencé à couvrir donc dañ couvrir fait bolé walé donc heure bi nga xamné deug ci lay waat. Mhm. parce que waat boobu mooy prestation serment mooy tax mu nekk ñu dëgg-dëgg ñu dugg nekk ne léegi président de la république. Mhm. bu boobaa nag da ngay gis conseil constitutionnel daal na ko nangu nañ sa waat gi installé nañ ne léegi comme. cinquième président de la République du Sénégal. Alors, monsieur Ndao, li nga wax c'est intéressant. Est-ce qu'on peut revenir en français, revenir un peu sur l'histoire des jours d'investiture au Sénégal Bien, alors, euh, les différentes investitures ont commencé véritablement à partir de 1963. Parce qu'en 60, on avait donc un président qui a été élu par l'Assemblée, enfin le, le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée élargie au niveau donc de ce qu'on appelle les assemblées régionales, puisqu'il y en avait à l'époque, et euh, les représentants des conseils municipaux. Mhm. Donc, il n'y avait pas de Cour suprême, et Senghor était donc euh, disons, investi et euh, installé par euh, Mamoudou C'est Mamoudou qui, est allé l'investir parce que c'était lui le chef de l'État avant sa prestation de serment. Enfin, après son installation. Donc, à partir de 1963, la première prestation, de serment a eu lieu au, au, au palais de justice. Mm-hmm. Parce que c'est là-bas qu'il y avait donc le, la Cour suprême et il a été reçu là-bas euh, euh, par le président Foster à l'époque, puisque c'était lui, avant Kebambe. La deuxième prestation, disons, bon, chaque fois qu'il a été réélu, il a prêté serment, ce c'est pas la peine. La deuxième fois, c'est quand euh, le 1er janvier 81, euh, Senghor a été remplacé par Abdou mhm. Et en ce moment-là, également, c'est toujours à la Cour suprême, c'est l'ancien palais de justice, là-bas que la prestation a eu lieu et euh, Abdou Diouf a été installé euh, par euh, le juge, le président Kebambay, mhm. dans ses fonctions de président de la République. La troisième, c'est le 1er avril, le, 2 avril 2000, avec l'entrée en fonction donc, du président Ouad, n'est-ce pas Cette prestation de serment a eu lieu au stade de l'amitié, qui est maintenant le stade Léopold Sédar Senghor. Euh, c'était la première fois qu'on faisait ça euh, au grand public parce que après il y a eu une modification qui dit que la prestation se fait en séance publique. Mmh. D'accord. Au lieu donc de l'Assemblée nationale ou, le palais de justice. Et euh, la dernière en date, c'est-à-dire la prestation du président Macky Sall, s'est passé donc au King Fad, mmh. où on avait donc installé un grand chapiteau, donc de grande tente, où il a pu donc prêter serment, donc également le 2 avril. Pourquoi le 2 avril Parce que le 2 avril, c'est la date de fin du mandat du président en exercice. Mm-hmm. Et c'est à midi. Ailleurs, aux États-Unis. À midi, Macky Sall n'est plus président du Sénégal. Oui, à partir de midi. Voilà. Et à partir de midi, donc, euh, le président Bassirou Diomaye euh, entre vraiment en fonction après avoir prêté serment. Parce que la prestation de serment, c'est ce serment qui est euh, recueilli par le Conseil constitutionnel qui montre que le président est entré en fonction et on l'installe. Merci, c'est important. Mhm. Alors, euh, c'est des moments, vous l'avez dit, c'est une nouvelle ère hein, qui s'ouvre pour le Sénégal, euh, des, moments historiques dans la vie d'une nation. L'investiture qui consacre aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau président, surtout élu dans des conditions comme vous le savez, démocratiquement. Donc euh, le Sénégal, avec ses élections, encore confirmé cette réputation de, modèle démocratique en, Afrique. Donc je, pense que c'est important aujourd'hui mhm. euh, pour les 17 millions de Sénégalais qui sont ici et qui sont ailleurs, en tout cas. C'est une grande fierté de voir aujourd'hui le Sénégal se relever malgré tout, malgré... Euh, cette tension qu'il y a eu avant les élections, malgré les troubles, et ce qui est important et ce qui est à retenir, c'est malgré tout, quand même, on a pu se relever, on a pu aussi se retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire aller aux élections et laisser les Sénégalais euh, faire euh, leur choix. Je pense que ce 2 avril encore, euh, va marquer en tout cas l'histoire politique du Sénégal, Mariam. Et, et à confirmer, quand on voit le nombre euh, euh, d'invités mhm. attendus ce matin, CICAD, le Mama, day gëna dëggal place bi nga Sénégal Amnoko, l'Afrique. Afrique et même au-delà parce que liñ fi jotta c'est quand même très grand à souligner. Oui, mhm. muy lu am solo parce que nos collègues, ko légui ah, su nekké président bi mi ngi wat midi war na fekk ki muy remplacer mu génn palais bi.

mon mandat jeex ba Voilà. Ah, très bien. Parce que, parce que précision, indi, uh-huh. parce que c'est essentiel aussi. Uh-huh. Parce que fin un mandat diarna, quand bien mandat moi commencé, quand de fois occuper palais. Uh-huh. Effectivement, bien du moi, c'est le mot locataire du palais. Moi nous sommes à ça, c'est l'ingénieur. Parce que soit rôle, euh, Mariama, même sur des métiers hôtel. Oui. Hein? soo fanaane ba ci suba. midi lañ lay génne. voilà check out. <laughs> <laughs> moo tax ñu wax le mhm. du palais c'est-à-dire à partir ba ce moment Bassirou Diomaye Faye devient le locataire. du du palais. Mhm. te loolu tamit lu tax muy am solo mooy dañuy wane ni kenn moomu ko. Mhm. réew mi moom moom moom li nga xam ne moom mooy palais présidentiel. noonu daal laa jàppee mbir mi. Oumou Kalsoum. wax nga fi léegi lu am solo. mooy surtout par rapport ak.

Euh, nekk na aussi c'est exceptionnel. parce que malgré tout ni avant les élections wax tension yi bi divergence yi euh, institution forte après tout nous avons décider quand même le politique nan la mhm. aussi tous les acteurs s'y retrouvent même ay ay boire. Mhm. je pense que c'est à préserver. C'est un acquis. Nous euh, continuons d'être euh, cette nation là nous. ni. Mhm. Très bien. Mhm. c'est très important ce que tu dis, euh, Oumou parce que au Sénégal, Ben Aston était la risée du monde. Les gens parlaient tout et n'importe quoi, si je peux me le permettre. Mais à la fin, on a fini par s'entendre devant l'essentiel. Mmh. Et je pense que, Monsieur Ndao, c'est important aussi de souligner cet aspect euh, de grande démocratie euh, du Sénégal devant le monde. Oui, c'est très important parce que euh, le, Sénégal est un petit pays. Mmh. <laughs> De par sa taille. De par sa taille. Mais très grande, de par Sur le plan de, son rang au mmh. niveau international, et je me réjouis de, de lire que euh, le président Diomaye Faye a dit que le Sénégal va maintenir son rang. Mhm. C'est très important. Ouais, c'est rassurant. Euh, ça, euh, c'est quelque chose qui a une très grande connotation. Mhm. C'est quand, par exemple, quand le président Macky Sall a été donc président de l'Union africaine, qu'on a pu obtenir le poste de siège donc au niveau du G20. G20. C'est très important. C'est des choses pour lesquelles les, les, Occidentaux, en tout cas le reste du monde, ne pouvaient pas accepter que quelqu'un d'autre puisse venir leur demander, mhm. n'est-ce pas, d'accepter l'Afrique comme continent faisant partie, donc du, G20. Bon, ça a été fait. Euh, d'autre part, la démocratie. Mhm. Mais en tout cas, la démocratie, disons, à travers le vote, nous la pratiquons depuis 1848, en même temps que les Français. Mm. C'est très important. La France, a voté pour la première fois le 30 et 31 octobre 1848. Mais le Sénégal a voté le même jour, le 30 et le 31 octobre, et a, a élu un certain Barthélemy Durand-Valentin, donc un mulâtre de Saint-Louis. Mhm. Donc, on ne doit pas avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce mhm. soit mhm. sur, disons, la participation euh, des citoyens à des élections pour désigner, choisir librement leurs représentants. C'est très important à souligner. Euh, peut-être que euh, je voulais revenir sur le serment euh, il va jurer, le, mhm. président Diomaye, euh, devant euh, tous ses compatriotes, devant ses invités de, marque. Alors, quel sens peut-être donner à cette, à cette tradition-là Bon, c'est d'abord un hommage qu'on rend au Sénégal même, en mhm. disant que voilà un pays où, disons, les alternances se font d'une façon mhm. démocratique, pacifique, et nous venons témoigner n'est-ce pas, de, de, de, ces événements-là. Mhm. Euh, deuxièmement aussi, c'est faire connaissance avec, euh, disons, le, le, président élu mhm. et, euh, comme on dit en Wolof, fédérer cette, disons, ces liens de coopération, de partenariat et d'amitié, de solidarité qui peut exister, n'est-ce pas, entre euh, donc, le pays d'origine, le pays mhm. donc, du président euh, en exercice, enfin le président qui est venu représenter son pays, et notre président élu. Mhm. Ça, c'est très important parce que euh, si vous n'entretenez pas, disons, des relations suivies avec les, les, différents régimes qui viennent, n'est-ce pas, enfin, avec les différents présidents qui accèdent au pouvoir mhm. au Sénégal, on, va avoir ce qu'on appelle euh, des, malentendus ou des incompréhensions. Mm. Et je crois savoir que l'ensemble des chefs d'État de la CDAO ont été invités, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, pour mm-hmm. pouvoir donc participer à euh, cette, euh, cette cérémonie historique. Et même pour le président élu, excusez-moi oui. Mariam, même pour le président élu, quand même jurer devant ses, ses, compatriotes, ça doit être quand même très symbolique, en, fait aussi très rude euh, dans, la vie. Ah oui, parce euh, que tout le monde est témoin. C'est-à-dire que, mhm. d'abord, on jure devant Dieu. Et devant les hommes. devant la nation sénégalaise. Mhm. Mhm. Donc, on prend toute la nation sénégalaise à, témoin. Mais aussi, on prend à témoin, euh, disons, tous ces chefs d'État, à travers eux, tous ces pays qui sont représentés et ceux qui n'ont même pas pu se déplacer, mais qui envoient souvent des, ambassadeurs, n'est-ce pas, pour les prendre en disant que je jure donc de défendre la Constitution, l'intégrité territoriale, etc. C'est très, très important. Ça, vraiment, vous avez bien fait de... Maman, je voulais juste ajouter concernant donc le locataire. Oui. Vous savez que théoriquement, mhm. euh, le nouveau président peut demander qu'on lui change donc l'ensemble du mobilier, la décoration, mhm. etc. Parce qu'aux États-Unis, mhm. le président de la République s'il prête serment à midi, le 20 mhm. janvier à midi, c'est à 17h qu'il entre au palais. Ah. parce Parce qu'entre-temps, il faut, il faut déménager les bagages du sortant, mais il faut aussi mettre les nouveaux euh, meubles, n'est-ce pas mhm. Et ça se fait rapidement. tout est programmé parce qu'on demande les couleurs qu'il choisirait, n'est-ce pas euh, Les tableaux ou en tout cas euh, certains objets qu'on voudrait mettre. C'est très mhm. important, cette transmission n'est-ce pas, des, des, du pouvoir, en tout cas, concernant euh, le locataire du palais. Mais quand on a vu euh, il y a quelques jours le président Macky Sall, président sortant, qui accueille son successeur au palais, qu'est-ce que, euh, que retenir de cela C'est exactement, disons, une préparation. Très bien. En lui montrant donc, c'est actuellement lui qui va être le maître des lieux à mm-hmm. partir d'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc il faut qu'ils puissent connaître aussi la maison, faire donc la visite. Euh, du, locataire ou du propriétaire, ça dépend, ou des maîtres des lieux, mhm. n'est-ce pas, et qu'ils sachent euh, bon, où se trouvent les, les, parties officielles, les bureaux, euh, les salles d'attente, les salles de réunion, etc. Bien sûr, la partie privée aussi, parce que tout est, tout est, tout est lié. vraiment montrer que désormais, mhm. Euh, les clés sont là. <laughs> <laughs> Très bien. Alors, dans cette émission, nous serons en direct, je vous le disais tantôt, euh, du SICA, du Palais de la République, mais également un peu partout à Dakar. Nous allons retrouver Ibrahim Ndong en direct euh, d'un hôtel de la place à Ebrahima, bonjour, bienvenue. Alors, c'est dans cet hôtel que loge, on va dire, le quartier, c'est le quartier général du nouveau président élu. Euh, ce matin, qu'est-ce qui s'y passe il, a déjà quitté, la délégation est partie. Que, pouvez, que peux-tu nous dire euh, Merci, Mariam Tramé. Bienvenue à Azalai Hotel où le président Jomai a installé ses quartiers depuis euh, le 24 mars dans l'après-midi, date à laquelle euh, il avait gagné les élections euh, du 24 mars. Alors actuellement, au moment où je vous parle, le dispositif est déjà campé, toute la sécurité est déjà sur place, comme vous le voyez, ceux qui sont chargés de faire l'ouverture de route comme les motards sont déjà là. voilà celui qui doit euh, ouvrir euh, la route, c'est-à-dire celui qui est chargé euh, de conduire le cortège. Et en plus, il y a le protocole. Cette voiture que vous voyez derrière moi, c'est le véhicule du protocole qui doit accompagner le président de la République et ses premières dames. Et je vais vous faire découvrir un peu le véhicule du président Bassirou Diomaye Faye un euh, véhicule de marque Audi, sur euh, lequel le président Jomai doit euh, monter pour prendre la direction de Djamnyadjo et c'est justement au centre des expositions de Djamnyadjo que la prestation aura lieu au niveau du grand hall des Cisco Comptes, justement le centre des expositions. Donc comme vous le voyez, je vous montre comme ça le véhicule du président euh, euh, à, l'aide de mon caméraman euh, Moussa Abba, qui est actuellement avec euh, Nounias euh, pour vous faire vivre en tout cas ces moments solennels de l'histoire du Sénégal. Et je vais vous montrer tout de suite le véhicule du président Jomai Faye, comme vous le voyez, c'est dans ce véhicule que le président va monter pour prendre la direction de Djamniadio au centre des expositions où il va procéder à la prestation de euh, serment d'un moment à l'autre. La prestation est prévue à 11 h et au moment où je vous parle, tout est fin prêt, en tout cas pour prendre la direction du centre des expositions de Djamniadio où le cinquième président du Sénégal, le plus jeune du, des présidents du Sénégal va procéder à la prestation de serment. Et Mariama, il faut dire qu'une fois sur place là-bas, ça sera l'occasion pour le président Jomai de recevoir le collier du grand maître de l'Ordre national du Lion, avec justement tous ses attributs comme la rosette, le ruban ou la cravate, euh, mais aussi euh, le grand collier, sans pour autant oublier la plaque. Alors, c'est un collier très symbolique, un collier facile à porter, un collier qui est un privilège pour ceux qui le portent, mais il est plus important de porter en tout cas les valeurs qu'incarne ce collier. Donc porter les valeurs qu'incarne ce collier est un sacerdoce pour le président de la République. Donc j'aimerais ji euh, Mariama may di ñu ngi euh, as tuuti nag ki nga xamantene ne di président bi dina wacc kon nag gis ngeen sécurité bi actuellement ñu ngi euh, ñu ngi ñu ngi def les derniers réglages ngir euh, wutali fi nga xamantene ne moo di rek jëm ci walu prestation de serment bi kon parce que on va vous laisser en tout cas vivre ces moments solennels vous aurez la primauté de ces images en tout cas le président Bassirou Diomaye Faye qui d'un moment à l'autre va entrer dans ce véhicule avec l'aide de mon caméraman Moussaba et Ousseinou Nias au Nous allons vous faire vivre ces grands moments de l'histoire de la République du Sénégal. Et voilà, comme vous les apercevez, le président Bassirou Diomaye Faye à l'image qui va prendre son véhicule direction Diamniadio pour la prestation de serment Mariama Diakana naa ne qui ne ki nga ne président djelna li nga xamante ne qui dugg naka noonu gis les premières dames aussi ñu ngi jël sen ngir wutali fi nga xamantene modi moo di euh, kon nak li moy li nga xamantene ñu ko fi dund jamono ji on va prendre le cortège pour vous faire vivre tout le reste sur le chemin en tout cas euh, Mariama kon nak euh, jamono ji nag ñu ngi wutali fi nga xamantene modi moo di ngir won len lepp li nga xamantene moy xew ci yoon bi di trajet bo xamantene dina jaar fi nga xamantene modi moo euh, mosquée omarienne mosquée omarienne nag buñ fa jógee dinañ dem fi nga xamante modi di poste medine avenue Malick Sy laata ñuy wutali autoroute à péage bi ba nopi egg fi nga xamante nak nag di centre des expositions bu Diamniadio kon nag euh, gis ngeen nag euh, image yi nga xamante mom lañuy la en l'instant Mariama Dramé Oumou kalsum, et Mama Moussa donc le moment est solennel, hein. le moment est très solennel. Donc euh, le regard dans le rétroviseur nous permet en tout cas de convoquer l'histoire et de nous intéresser sur la manière dans laquelle, la manière atypique avec, la, avec laquelle plutôt le président Jomai a été élu à la tête de ce pays. Donc tout simplement pour dire que c'est le décret divin qui a permis aujourd'hui au président Jomai d'être à la plus haute marche de l'État, la magistrature suprême. Qu'on a euh, gis ko ambiance bi lañ fiy prestation de serment bi ñu prévoir à 11 h mais déjà à 10 h une minute ki nga le président Jomai Duguna Otom, les premières dames naka noonu ñoom ñoo protocole bi nopi na léegi nak ñu daldi di wutali fi nga xamantene modi moo jamniajo nak c'est au niveau du centre des expositions au niveau du grand hall des six que compte le centre des expositions la wara amal li nga xamantene modi prestation de serment bi alors dina nek un moment solennel hein, un moment très solennel parce que tout simplement euh, gannaaw ba mu waatee ba noppi nag dinañ ko jox li nga xamante ne moo di euh, le collier du grand maître de l'ordre national du lion ak attribut yëpp yi muy àndal bu ci mel ni la rosette bu ci mel ni la plaque bu ci mel ni bi grand collier bi nag mooy mujjee ñu ko koy takkal muy un collier ah Mariama boo xamante ne oyof na loor ci euh, takk mais très symbolique en termes de responsabilité parce que

tëgmal ci lu jëm ci walu trajet bi trajet après euh, jaar fi nga euh, mosquée omarienne en passant bien sûr euh, et ça sera sans doute l'occasion de voir les Sénégalais yi nga dañuy cortège président CLB la tenue jóge fofu dem postu Medine, postu Medine, buñ Konak. fa jaar avenue Malick après avenue Malick Sy ñu daal di jël autoroute à péage bi daal di wutali fi nga xamantene modi kon nak au moment où je vous parle au moment où je vous parle actuellement genn nañ fi nga xamantene modi moo Azalai Hotel gis ngeen motard bi nek suñu kanam ñom ñoy diriger li nga xamantene modi convoi bi donc taxawagum nañ pour le moment di xaar le reste du convoi dal di génn ngir ñu dal di wéyal li nga xamantene modi moo yoon bi donc rappeler que ne ki nga xamantene tay moy basirou Bassirou Diomaye euh mu ngi am lu toll ni ci 44 ans il est né euh, certain 25 mars 1980 te Njaanjaay ci Njagañaaw mu nekk nag koo xamante ne il a long toujours euh, en tout cas euh, réclamé ses origines euh, rurales muy koo xamante ne nag daf boo demee fi nga xamante ne moo di Njaga Njaaw ay mbokam on a rencontré ay waajuram bu góor ay waajuram ay nijaayam ki nga xamante ne moo di trondoom di Jomaay mu nekk un professeur buy jàngale ci États-Unis mais moom ñu ngi mu ngi xamle ne le fait que nous atteindre un certain niveau d'études n'enlève à rien le caractère paysan bi nga donc mom, c'est un professeur d'université aux États-Unis mais à chaque fois nous avons bu un fi nga euh, parce que Ibrahim, je xam. Ibrahima xam dinañu dellu ak euh, cortège bi nga président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fële euh, Diamniadio di euh, départ en attendant sur le plateau on l'a vu hein c'est des moments très forts c'est des moments également historiques pour l'histoire du Sénégal Maman ma président Bassirou Diomaye départ génn ci hôtel Bamounek, mu nekk ak ay cortège yi wër gunge centre des expositions bu Diamniadio. waaw un moment fort parce que sooy xol même en tant que reporter. Mhm. loolu dafa donc émotion bi ni la jàpp. parce que événement la yoo xam ne aussi ci ci ci ci wàllu reportage dafa baax aussi mhm. journaliste di ko dund. Mhm. léegi bi muy wax léegi monsieur Ndao bi muy wax léegi en 2012 prestation de serment Macky Sall ci King Fahd Place yàlla dafa def ma dundoon ko ak euh, Mignel Barro ñu defoon direct bi mais da nga wax loolu rek automatiquement sama xel dafa dem. Mhm. ni maa ngi toogoon dafa mel ni comme. Mhm. maa ngi toogoon ci biir bâche bi jàkkaarloo ak prestation de serment bi pour wax rek ne ci ci histoire déjà ci journaliste bi sax daf lay marqué ci mhm. événement. mooy li ñu toogee ni kon sant yàlla la Bassirou Diomaye fay aussi gis nañu ñi nga xam noonu la génnee ak ni mu duggee ci oto bi. Euh, xëy na remarque bi ñu ci gën a rek mooy ñaari soxna. ndax sànq yaa ngi wax ci palais bi. bu bagage génnee nit ñi génne ngeneen ñëw mais bi yoon nag day wute ndax bi yoon dootul doon benn soxna ñaari soxna lay doon loolu Sénégal mën na ko sant yàlla ndax aussi loolu nouveauté la mhm. wax dëgg yàlla nouveauté la Oumou Oumou Kalsoum mooy euh, oui c'est des c'est des moments forts quand même surtout euh, pour lui-même de de le président Bassirou Diomaye Faye euh, être élu président de la République je pense que ça n'arrive pas à tout le monde euh, c'est une très grande responsabilité aujourd'hui euh, pour euh, Bassirou Diomaye Faye. Ibrahim Long l'a rappelé, il est encore jeune, en tout cas le plus jeune président depuis, que le Sénégal quand même est, indépendant. Mhm. Il a 44 ans et aujourd'hui il voit cette grande nation qui lui confie ses, ses, destinées. Quand même, ça ne doit pas être du tout en tout cas facile. C'est un honneur, oui, mais aussi c'est une grande responsabilité euh, pour euh, le, président élu Bassirou Diomaye Exactement. Et rappelez également qu'il sera le plus jeune président en mhm. exercice sur le continent. Alors, professeur, euh, professeur je peux vous appeler ainsi, Hein, monsieur Ndao, je vais vous appeler également professeur, <laughs> parce qu'on apprend beaucoup de vous également. On l'a vu, hein, le nouveau, le président élu a, quitté euh, son hôtel, direction euh, le centre des expositions du CICAD, pour sa cérémonie de prestation serment, accompagné de ses deux épouses. N'est-ce pas également historique pour notre pays oui, c'est tout à fait historique et euh, j'invite tous les téléspectateurs à bien retenir tous ces moments-là parce mhm. que plus tard, euh, je ne sais pas, dans 10, 15, 20 ans, ils vont dire Ah oui, du temps où, le 2 avril 2024, comme le rappelait tout à l'heure Maman Moussa, il s'est passé tel événement, j'étais présent, et tout à l'heure, il a rappelé euh, le 2 avril 2012. Mm-hmm. Ceci montre quoi Montre que les fêtes historiques sont des fêtes où, au moment où on les regarde, on n'a pas l'impression que c'est l'histoire. Mais c'est par la suite, après, qu'on se dit ah, comme disait Napoléon, j'étais là, mhm. j'étais présent, ou je l'ai vu euh, de mes yeux. Euh, euh, la nouveauté, bon, bien sûr, on l'a dit, on a le plus jeune président élu mhm. Mhm. en, Afrique. Ah, ça, c'est très important, à 44 ans. Deuxièmement, c'est, disons, le reflet de l'actuelle, disons, composition de la population sénégalaise. On dit qu'il y a plus de 70% des Sénégalais ont moins de 30 ans. Euh, c'est normal donc euh, que le plus jeune, enfin, qu'en tout cas le, un des candidats les plus jeunes, parce qu'il mhm. il y a une autre candidate qui, peut-être était jeune, mhm. en tout cas qu'un candidat le plus jeune, euh, disons, soit élu à la tête de, la République du Sénégal. Il faut dire aussi que si on regarde les différentes phases, disons, d'alternance, Senghor avait 29 ans de plus qu'Abdou Diouf. Mhm. Entre Abdou Diouf et euh, Ablaïwad, il y a à peu près 9 ans de, différence. Mais entre euh, Ablaïwad et Macky Sall, euh, il y en a un peu plus, je, mhm. n'ose pas donner le chiffre, mais entre Macky et Bassirou il y a pratiquement 24 euh, ans à mhm. peu près de, différence. Donc ce qui veut dire que euh, c'est des sauts générationnels qui entrent dans le bénéfice de, euh, du progrès du pays, dans la démocratie et euh, dans pratiquement toutes les accords. Les gens ne font pas attention, mais nous qui avons un peu vécu, nous mhm. voyons les évolutions euh, depuis que le pays est indépendant jusqu'à présent. Chaque président qui est passé a apporté une touche particulière, a donné, disons, un élan supplémentaire à la marche du pays. Et comme j'ai l'habitude de dire, cette marche du pays, ne s'arrêtera jamais. Mm-hmm. Et, ce qu'on retient dans ce que vous venez de dire, c'est que dans tout ce qu'on fera dans ce pays, il faudra compter sur sa jeunesse, maam loolu de femme solo. Wa, am solo wax na ko léegi ndaw yi li ñu représenté dafa am solo soo leen waxee dañ naan la ñoo fol président bi. bien que man boobu ak damay wax ne ndaw yi fo ñu folu ñu ñoom rek président bi tamit parce que xam nga fii dafa bari ay jeunes adultes Sénégal. dafa bari beaucoup ay jeunes adultes. nan ngay woowee jeune adulte waaw jeunes adultes. mooy ñi nga que ne daanaka ñi ngi doog a ay. seen jeunesse. Mhm. mais aussi du du ñu mag trop trop trop mhm. trop trop. parce que sooy sooy sooy xool même si tranche dage bi tey jii ñu bare ñoo ak seen i njaboot daanaka magante wu ñu lu bare. Mhm. dañuy toog ñooy waxtaanandoo ñooy diisoo ñooy ba nga xam ne si seen ni ñuy réfléchir sax lu ci bari dañ koy partage moo tax Sénégal aussi dëkk bu neex la wax dëgg yàlla te lépp mi ngi tàmbalee ci famille yi ndax si dëkkuwaay yi voisinage bi. Mariama loolu aussi jar nañu bàyyi ci Amna Sololol euh, Mamania donc euh, li nga qui wax ci walu euh, Sénégal au moins on l'a vu cette journée n'est pas comme les autres au Sénégal aujourd'hui je rappelle juste que le président Bassirou Diomaye Diakhar va prêter serment mhm. et sera installé pour diriger les rênes de ce pays le professeur l'a rappelé tout à l'heure petit pays de par sa taille mais très grand de par sa démocratie et son histoire alors, nous allons retrouver Ibrahim donc qui suit pour nous le cortège du président élu en direction du CICAD. Ibrahima, euh, vous êtes à quel niveau Maria nous venons de sortir euh, de l'Azalaï Hôtel, direction euh, Et au moment où je vous parle, euh, le cortège est au complet pour euh, prendre la direction du centre euh, des expositions de Djamdjadjo et à travers euh, la route, on voit quelques sympathisants en tout cas saluer le cortège présidentiel pour vraiment assister à ce moment solennel de l'histoire du Sénégal. Donc nous allons passer par le tunnel de Soumbedjoum direction Moscou omarienne en passant par le rond-point Médina et ensuite prendre l'avenue Malixi pour euh, pouvoir continuer vers euh, Djam où le président élu va procéder à la prestation de serment devant une parterre de chefs d'État et de gouvernement.

bi nga xam balaa ñuy egg nag fi nga xamante ne moo di jam ñaajo ñu gis ne nag euh, comme ni ngeen ko gisee nii ñu ngi ci biir tunnel bi actuellement ngir euh, wutali fi nga xamante ne moo di jam ñaajo mais Mariama li ñu seetlu mooy euh, fi ñuy jaar gis na ñenn ci askan wi ñuy génn ngir vraiment di tàccu cortège u président Bassirou Diomaye jaxaar fay ci yoon bi ñu ngi fii nag actuellement ci corniche bi buñ fi jógee nag dañuy jaar ci fi nga xamante ne moo di mosquée omarienne gannaaw mosquée omarienne nag ñu jaar tamit fi nga xamante ne moo di euh, rond point medina avenue Malick Sy jël autoroute à péage laata ñuy yegg fi nga xamante ne moo di centre des expositions bu Diamniadio kon nag gis ngeen ambiance bi ambiance bi nga xamante ne mooy am ci euh, mbedd yi actuellement ngir uh, tatagal waaye tamit uh, tàccu gunge cortège bi nga xamante président basiru Diomaye Faye ànd seeg les premières dames ñoo fi nekk ak uh, toute la sécurité requise ngir gunge ko fi nga xamante ne moo des expositions bu Diamniadio kon nag gis ngeen jamono ji romb nañ maison de la presse ñu ngi nii nag euh, fi nga xamantene modi euh, mosquée omarienne ñu ngi jël mosquée omarienne wutali nak euh, fi nga xamantene modi poste medina lepp nak ci ay nit yu génn pour la circonstance ngir gungé cortège au président Bassirou Diomaye Diakhar fay ci bés bi nga xamantene c'est une date qui sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, plus jeune président du Sénégal et même je dirais de l'Afrique, qui va d'un moment à l'autre euh, devenir officiellement le cinquième président du Sénégal après l'installation bien sûr euh, du Conseil constitutionnel par l'intermédiaire de son président Badio Camara et ça sera au moment d'un moment à l'autre. Donc euh, Mariama di wax rek ne Bassirou Diomaye Faye nag euh, bu ñuy wax rek dañuy wax ne histoire dina ko bind ndaxte mooy ki nga xamante ne moo di président de la république bi gën a ndaw bu Sénégal am ñeent fukki at ñeent waaye nag nekk koo xamante ne tamit parcours am dafa nekk lu particulier la daanaka ñu bëri sax jotuñu ko xam yàlla def mu nekk tey ki nga xamante ne mooy jiitu réew mi Euh, nous sommes actuellement euh, pratiquement euh, dans les murs de la RTS hein. nous traversons actuellement l'avenue Malexia en face de la grande mosquée pour prendre la direction de la route nationale qui nous mène vers l'autoroute à péage. Alors, nous voyons que les populations sont massivement sorties pour l'occasion pour accompagner en tout cas le président Djamo Aïe Faye dans ce cortège présidentiel, comme vous le voyez. Et voilà, les personnes euh, sont sorties euh, pour euh, immortaliser ce moment solennel, un moment qui sera marqué d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire du Sénégal. Donc le moment est solennel. et c'est pourquoi aujourd'hui, les citoyens ne se font pas prier pour assister à ce départ direction Djamnyadjo. Mariama, il faut tout simplement, et c'est bien de le rappeler, que euh, Bassirou Faye, après son installation, sera le plus jeune président de l'histoire euh, du, du, Sénégal. Et pourtant, il y a de cela 5, 3 ans ou même un an, il n'était pas très, très, très connu du grand public. Mais c'est un décret divin qui fait qu'aujourd'hui, que le cinquième président du Sénégal est un jeune de 44 ans, né à Ndaganyao le 25 mars 1980. Un jeune qui a toujours, euh, euh, en tout cas, toujours, euh, qui s'est toujours identifié par des valeurs comme l'humilité, le courage, entre autres. Et léegi nag euh, mais euh, dinañ def lépp rek euh, ngir adapté wu à cette situation le temps que ñuy eggu egg fi nga xamante ne moo di Diamniadio kon nag di wax rek ne tey il est important ñu wax ci ki nga xamante ne moo di le nouveau président ne nekk na koo xamante ne bi ñu jaaree ci fi nga xamante ne fa la defee lycée di le lycée Demba Diop de Mbour de 1997 à 2000 découvrir nañ fa ay et appréciation de la part de ses professeurs mais aussi euh, de la part euh, du proviseur Djoumakor Djouf, il nous a il nous a fait plaisir de piocher dans les archives pour nous. ñu yenn a yi nga xamante président Bassirou Diomaye Fay euh, de 1997 bi ba 2000 euh, bi ko yàlla mayee mu am bagam donc depuis boobu ba léegi nag euh, ci loolu la nekk ñu gis ne actuellement ñu ngi euh, fi nga xamante ne nag kon nag oui donc, qui euh, suit pour nous le trajet du euh, cortège du président élu Bassirou Diomaye qui se dirige actuellement vers le centre euh, des expositions du CICAD où il va prêter serment donc euh, mama ñoo ko gisandoo. ñu koy gis ah mi ngi di di dem peut-être que Ibrahima Ndong dina dellu soit euh, léegi. je crois mhm. que yàggatul. ñu ngi ci axe bi nga xam ni mooy euh, yoonu mars bi mi ngi lay féete sa sa ndeyjoor soo tollee fii. su jàddaatee nii léegi rek di nga gis day jël ligne mm-hmm. bi nga xam ne moom mooy dem fi nga xam ne mooy CICAD bi cortège présidentiel nag buy buy buy génn souvent da ngay gis nit ñi dañu taxaw gis nañ tey nit ñi génn bu baax ñu vraiment pour mën a sargal président la république mm-hmm. sécurité bi aussi ni ñu ko yokkee waaye itam yaa ngi gis ci wàllu oto aussi ni nga xam ne moom mooy disposition bi yooyu yëpp ci wàllu sécurité la bokk pour wane ni nag léegi président Bassirou Diomaye Faye beneen sécurité moom la euh, am te loolu it euh, mooy daraja bi nga xamee ni kon yàlla jox na ko ko moo wax na ko léegi Ibrahima doom ah. décret divin loolu moom xam nu ma ko mën a firee sax mais <laughs> dogalu yàlla ko yàlla euh, dogalee noonu la uh-huh. ko nit ñi di nangoo te Sénégal yëpp nangu nañ ko cinquante quatre et quelques uh-huh. de suffrage loolu defe lu lu mandargawu la waaye it euh, élection au premier tour uh-huh. dafa am solo nekk na loo xam ne it mën nañu wax ci histoire tamit lu ñuy jàpp la gis nga fii léegi nii dafa mel ni ñaari yoon fii la ñuy teqalikoo ndax sa càmmoñ da ngay am fi nga xam ne mooy jëm euh, Padois mm-hmm. sa ndeyjoor nga am fi nga xam ne moom mooy yéeg ci autoroute à péage bi autoroute à péage bi tamit dañ koy gërëmee suñu ay président mm-hmm. ndax fii ngay gis ni ci ay jamono amoon na jafe-jafe yu bëri yi fi nekkoon yoo xam ne kenn yaakaarul woon dina mës a am autoroute à péage waaye yàlla ak Ablaye Wade mu wane fa xarañteef gu mat sëkk bi président Macky Sall ñëwee moom mu wane xarañteef gu mat sëkk mhm. eggale li nga xam ne autoroute à péage bi dem sax ba génn Ndakaaru ba dem Diamniadio dem boor yi Mbuur tey jii ñu ngi nem ba boor yi Kaolack du ñàkk moom Bassirou Diomaye Faye bu ñëwee ci réew mi incha mhm. li wax ci wàllu autoroute à day daj day daj te dina ndax euh, ressources yi mi ngi yokk ci wàllu pétrole euh, xéewal la ci wàllu gaz itam président di ñëw di fekk lu mel noonu. am na solo mm-hmm. te ñi fi jógee it gis nañu ne teg nañu ay uti de travail yu bare bare yoo xam ne incha allah xaalal lañ ko ndaw mu mel ni. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye te bu ko jëriñoo moom it na gis yoon bi gis nga. kon léegi yéeg nañu ci li nga xam ne moom moo di. autoroute à péage bi. saa yoo xamee ne Ibrahima Ndong defe naa jekkuwaat na rek dina mën a jëlaat euh, bi fàttali rek nekkoon. ñi ngi jëm fi nga xam ni moo di jam Diamniadio Diamniadio aussi dafa nekk pôle boo xam ne war nañ ko mën a présenter mhm. ndax ci melokaan fii ci réewu Sénégal daanaka xew-xew yu bari léegi ñu ngi koy yóbbu Diamniadio wax na ko sang mhm. président Macky Sall bi ñu koy fol ñu ngi ko defee woon ci fi nga xam ne moo di King Fahd Palace privé la ah privé la maanaam euh, du loo xam ne nguur gi moo ko moom diggante bi Macky Sall moom ci boppam bi mu foloo mu xam ne nag xam naa Ibrahima Euh, est déjà est encore mhm. prêt. Donc Ibrahima, vous êtes, euh, vous ah, avez quitté, euh, oui, vous avez quitté l'autoroute Limamoulaye pour l'autoroute à péage, direction SICAD, toujours avec le cortège du président élu. Effectivement, effectivement, Maria Ouattara, nous sommes actuellement sur l'autoroute à péage, direction Djamnyadjo, la dernière étape avant l'installation dans ses fonctions du nouveau président. Et euh, là, le cortège est vraiment euh, en train d'appuyer sur euh, l'accélérateur. Hein. Et c'est ce qui explique le, le vent que vous entendez, parce que c'est pour cela que nous voulons tout faire pour en tout cas vous faire vivre ces grands moments, ces grands moments très importants dans l'histoire du Sénégal donc euh, di leen wax ne rek ne Mariama Dramé jamono ji nak ñu ngi ci fi nga xamante ne moo autoroute euh, à péage bi au niveau du technopole waaw nara dépassé fi nga xamante ne moo di technopole bi jaar buntu Pikine waaye nak euh, via l'autoroute à péage laata ñuy wutali nak fi nga xamante ne moo euh Diamniadio en passant bien sûr par Rufisque Mbao Kermassar ak yunu mel kon nag euh, jamono ji ñu ngi ci autoroute à péage waaye nag euh, léeg-léeg réseau bi day dagg. Pal bi nga xamantene moy cortège au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu ngi ni nak gis ngeen ko ci autoroute à péage bi di dem feulé ci centre des expositions pour nak prestation de serment bi Oumou Kalsoum je pense que euh, euh, en regardant ces images aujourd'hui quel est le sentiment qui t'anime personnellement toi en tant que Sénégalaise euh, beaucoup de de de fierté oui je suis aussi soulagée parce qu'à un moment donné quand même voilà on a eu tous euh, quand même euh, des incertitudes par rapport euh, à tout ce qui s'est passé dans ce pays dernièrement. Mais aujourd'hui encore, je suis fière de voir que mon, pays quand même reste grand, hein. tient toujours son, rang, son rang, comme l'a dit le président, le président élu. Et ça confirme toujours cet adage qui dit les hommes passent, mais quand même les institutions demeurent. C'était le président Macky Sall et aujourd'hui, on a un nouveau président, euh, Bassirou euh, Faye. Et ça montre toujours que le Sénégal reste debout, reste cette nation-là avec euh, ses principes, reste cette nation-là avec, euh, avec sa réputation de, de, modèle de démocratie mhm. en, Afrique. Donc aujourd'hui, je pense comme tous les Sénégalais, hein,

jàmm rek lay lay mujjee. Mm-hmm. parce que tamit dafa am lu nga xam ne yàlla moo ko def fii. yàlla moo ko moo ko moo ko sos fii samp ko fii te xam naa doyen ndaw dina xam lu wax ndax nag bu weesoo wàllu politique. ci wàllu mm-hmm. diine déjà ñun nous sommes bien implantés. toog mm-hmm. nañu ci wàllu aussi ay médiation ak i négociation saa yu nekk di gis ay nit daanu jóg dem dox tànku jàmm mm-hmm. Mm-hmm. te ay nit yu ñuy déggal lay doon mm-hmm. moo tax saa yu nga xamee ni aussi am na ay yenn yu rëq rek jarul tiit jarul ragal xëy na nag bu ñu naagu mais jarul tiit jarul ragal ndax ñu nit ñu neen la tey jii boo gisee Bassirou Diomaye Faye tey bu demee jàkkaarloo ak Macky Sall xam nga la ñuy a waxante séeréer bi day ñëw na nga nekk di wutu alpulaar bi la ñuy njëkk a loolu loolu c'est que mooy Sénégal loolu mooy c'est yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ne aussi si la nit ñi di jaar mm-hmm. pour régler problème yu bare bare bare bare tey jii du ñàkk Ousmane Sonko invité Macky Sall foofu en Casamance ñu toog ñu waxtaan mm-hmm. c'est pas pour rien aussi doyen xëy na moom koy gën a xam administration du Sénégal dem nañu ay jamono boo demee Casamance da gis séeréer lañ fay affecté comme gouverneur wala préfet. Mhm. mu war a régler ay problème waa Casamance te damay gën a yomb nga gis ñu dem. yóbbu benn pulaar fële boori Fatick. Mm, mais souvent boo ko yóbboo séeréer xëy na wala keneen si lay gën a am problème. Mm. tey autoroute à péage bi mu ngi nii samp na. tey ñu ngi koy euh, romb nii nga koy gis nii économiquement aussi da ngay jàpp ni li nga xam ne moom mooy. moom mooy euh, autoroute à péage bi ci wàllu koom ak ci wàllu infrastructure dafa am solo mhm. ci dëkk bu mel ni Sénégal Mama Niang am na solo lool donc euh, Ibrahima Ndong moo nekk ci yoon bi mais fële ca euh, Diamniadio beneen Ibrahima moo fa nekk muy Ibrahima Diédhiou Ibrahima bonjour vous êtes en direct du CICAD où le président Bassirou Diomaye Faye est attendu d'un moment à l'autre quelles sont les dernières informations que peut-on retenir on a vu hein, la salle est à son comble. Hein. Ibrahim Ibrahima que nous retrouvons en direct du CICAD, le centre des expositions. D'un instant à l'autre, la cérémonie va démarrer. Vous voyez euh, justement sur ces images euh, toutes ces personnalités qui sont euh, présentes pour assister à ce rituel républicain, l'investiture du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars 2024 avec 54,28% des euh, suffrages exprimés. Un vote euh, qui ouvre euh, sans doute une nouvelle ère au Sénégal. C'est la troisième alternance démocratique dans notre pays et c'est ce plus jeune président âgé de 44 ans qui est né à Niagagnao dans le département de Mour, euh, non loin de la commune de Sanyara, justement, euh, ce jeune Sénégalais qui a fait euh, l'école nationale d'administration, qui est inspecteur des impôts et des domaines, et qui a été un brillant élève, comme on le soulignait dans les différents reportages proposés dans le journal télévisé c'est Bassirou Diomaye Faye donc qui va présider aux destinées du Sénégal et qui va succéder au président Macky Sall. Alors ce matin, il y aura la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye, mais également tous les honneurs qui sont dévolus à son rang lui seront euh, justement attribués et ce sera l'occasion de l'écouter euh, dans son discours, sa première allocution officielle à suivre en direct sur la RTS à partir de Diamnia Ramaboui. maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm si centre des expositions de Diam Diadio. jërëjëf Ibrahima Diédhiou ñu ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy top fi ci euh, comme ni nga waxé euh, ci centre des expositions bu Diam Diadio euh, ñu ñëw nak teew ci wat bi nga xamante mom moom la juróomeelu njitu réewu Sénégal fas wat bu sa kanamee ci kanamu conseil constitutionnel mu jëm ci dal wat nak la fas rek yoré réew mi muy le plus jeune président ci taarixu politique au Sénégal euh, dit son excellence euh, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, ñu tabb ko comme ni nga ko waxee léegi ñaar fan ak ñeent ci weeru mars bi mu tudd poog nag bés weer ba mu juddoo moom mi ngi judd ñaar fan ci mars 1980 ca Njagañaaw comme ni nga ko waxee ci diwaanu Thiès Ibrahima ñu jàpp rek ne mi ngi école ci mission catholique locale fofu ci dëkk ba maanaam daal secondaire mi ngi ko defee ci lycée Demba Diop euh, bu Mbour fa la amee baccalauréat am daal di ñëw nag fii ci Dakar ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar am fa maîtrise am ci wàllub droit euh, foofu nag la defaale concours ENAM am nag nekk inspecteur de impôts mu doon nag parcours bu am solo ci ap gone bu nga xamante ñett fukki at ak ñeent rek la am te Ibrahima nag loolu am na solo loolu xam nga bi euh, président Macky Sall jëlee réew mi 2012 dañ doon wax naan moom mooy président bi nga xam nga ngi après les indépendances bu mhm. Sénégal waaye kii tamit mën nañu wax né euh, waxuma la après les indépendances waye nak mom euh, xalé la mu juddoo 1980 wax dëgg yàlla euh, jeune la té nak loolu dafa war tax ñu wara bayyi xel bu baaxa a ci ndaw Sénégal parce que tamit ils sont capables euh ñu nekk njitu rew tax gis nga rek temps yé ben reportage bu suñu natango Ibrahima Ndong defon ci lii sa ba xale yi dem nañu ba bëgg voilà gis nga gis nga xam nga

Euh, toftal ci Abdou Diouf toftal ci euh, Ablaye wad ak it président Macky Sall tey euh, Bassirou Diomaye fay mom moko ko def kon ñi nga gis ni ñom soxna Aïda ci ñom soxna Amsatou saw sidib ay personnalité gis nañ tam Cheikh Tidiane Dieng nga xamni candidat la won tamit ci élection yi ak kilifa yu bëri teew nañ fi Ibrahima tam amna ay gan yi nga xamni ñi ngi joge ci rew ñu nu dendal ñew ngir tewé lu am solo li di xew fi ci Sénégal. Bien sûr gis nañu sax président Cap-Vert, un président Neves bu Cap-Vert moo moo moo duggoon si woon fii euh, gis nga li tamit euh, si li ñuy Sénégal Madame dalal gan xam euh, yu taaru yi nii lañ Sénégal

fay dem ca palais de la république fekk le président Macky Sall mu jox ko lenga yi gis nga euh, li nga xamante moo di euh, Sénégal Mankeur Ndiaye di ministre des affaires étrangères mooy dalal président Sierra Leone ah euh, le président Madabio Julius Madabio moom moo agsi léegi Sierra Leone nekk tamit de euh, Sénégal lool euh, alors le président Julius Madabio de la Sierra Leone qui vient de faire son entrée au centre des expositions de Diamniadio accompagné du ministre des Affaires étrangères Mankeur jai voilà une des personnalités euh, les plus euh, euh, connus dans la diplomatie sénégalaise euh, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères dans un premier temps. Voilà, Marc Diaye qui accueille les hôtes du Sénégal, le président Julius Madabio, accompagné par le secrétaire général justement du, ministre, du ministère des Affaires étrangères. Et vous voyez, tout le dispositif est en place pour que la cérémonie se passe dans les meilleures conditions. Il s'agit d'installer le président de la République du Sénégal. Et à partir euh, de ce jour, il sera le chef de l'État, chef suprême des armées. Euh, il va euh, conduire justement ce pays vers ses performances tant attendues, hein, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz qui nous tombe du ciel. C'est une chance pour le Sénégal, une bénédiction. Mais également, il va devoir présider aux destinées du Sénégal jël ay ndogal si anam yu bëre si secteur yu bëre euh, ngir mbir yi euh, gën a mën a jàppandi kon nag euh, ni nga koy gisee nii rek président Sierra Leone moo agsi Rama Boy. waaw président njiitu réew Sierra Leone moom ngeen gis noonu moom moo agsi fas yéene teew ci xew-xew bi waa Guinée Bissau aussi Ibrahima dañu teew waa Gambie ndax gisoon nañu fii njiitu réew Gambie di président Adama Barrow ñëpp dinañu teew Euh, Manka Ndiaye nag di jawriñ gi ñu dénk wala affaires étrangères moom moo leen di dalal noonu teeru leen ngir nag euh, mën leen a gunge ba ñu toog

Euh, président Mali Assimi Goïta mon hein, mo, agsi euh, euh, moo fi président assemblée nationale du Mali mon fi teewal ki nga xamante modi, moo di suñu Mali nga xam Ben fédération nous bokkoon Ben mais l'exemple sax ñu nous avons beaucoup de devise un peuple en but une foi avons beaucoup de couleurs de drapeaux Nous euh, avons tamit suñu ay mbokk yu ñu jege euh, kon le président Assemblée nationale Mali le président de l'Assemblée nationale du Mali qui vient de faire son entrée et qui va rejoindre la salle euh, pour les invités d'honneur de cette cérémonie d'investiture du président Bassirou Diomaye Faye Ibrahima comme li nga ko waxee sànq noonu la président Bassirou Diomaye Faye dafa tombé euh, moment bi nga xam ñoo ngi waajal exploitation yu njëkk ci wàllu pétrole ak gaz. loolu nag nekk li nga xamante ne xale yi ñu ngi ciy xaar lu bëre bëre bëre ngir nag ñu mën a am si lu ñuy euh, yëngu waaye tamit lépp lu aju ci wàllu euh, li gën a soxali réew Sénégal doolu si la mu soxaliku woon ñoo ngi ko ci xaar bu baax a baax ba tey gan yaa ngi ñëw. kii mooy ceem Thiemako Mayle Koné. Moni, vice-président Côte d'Ivoire, nekkoon gouverneur banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest euh, yàggoon Sénégal l'ol, euh, léegi nag moom vice-président bu Côte d'Ivoire Momo Axifi. agsi fii euh, gis Sénégal ñoom protocole diplomatie gàcce ngaalaama dañ ko xam mën ko gérer gis nga bu am plaque nga ban la kon le vice-président de la Côte d'Ivoire qui vient de faire son entrée au centre des expositions de Djamnyadjo. Euh, le protocole est là pour accueillir euh, justement les invités du Sénégal pour l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, Kiemoko Melekone, vice-président de la Côte d'Ivoire qui fait son entrée au centre des expositions de Diamniadio, la Côte d'Ivoire qui est un pays euh, frère, euh, voisin, c'est avec le Sénégal, l'une des locomotives hein, de la zone UMOA, avec euh, justement cette institution qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'il a connue euh, et qu'il a dirigée pendant plusieurs années Thiemo Kome les connaît ak Sina. ñu rek Sénégal le Côte d'Ivoire euh, Ibrahima ay au Kharito lañu li ci mujj rek mooy kan bi ñu mujj a Sénégal gis nañu leen seen taxawaay ni mu rafete woon ci dalal suñu gan gaynde yi. Mangok, ngoog uh, am na gan bu agsi Mankeur Ndiaye diko dalal. Uh, président je pense que c'est le président de la commission de l'Union africaine. Euh, qui euh, vient d'arriver. et euh, accompagné par euh, Mankeur le ministre des Affaires étrangères. voilà moom moom euh, moom ñëpp la xam. <laughs> parce que nekkoon na fi ministre des Affaires étrangères. Mm. avant muy dem Nations Unies. Euh, dem jiite euh, mission des Nations Unies bu nekk Congo voilà. alors donc nous allons retrouver Ibrahima Ndong qui euh, est sur la route en direction du SICAD. Ibrahima vous êtes à quel niveau presque arrivé euh, Mariam Dramé, nous sommes, actuellement à l'entrée presque du Centre international de conférence Abdou Diouf, où euh, en face euh, se trouve le centre des expositions. Et c'est là où le président Bassirou Diomaye Faye doit effectuer la prestation de serment. Comme vous le voyez sur ces images, hein, nous sommes arrivés au CICAD et d'un moment à l'autre, euh, le président Bassirou Diomaye Faye va entrer dans le centre des expositions au niveau du Grand Hall où il va procéder à la prestation de serment devant une parterre de chefs d'État et de gouvernement qui, pour l'occasion, sont nombreux pour assister en tout cas à cet euh, événement. Alors, euh, sans doute, comme vous le voyez sur ces images, on voit que les présences des invités avec ces images ne souffrent d'aucune contestation. On a vu beaucoup de véhicules à l'entrée de Djamnyadjo, des invités qui sont venus un peu partout, hein, vous l'avez dit, dans la sous-région, mais aussi au niveau euh, du Sénégal, sur l'ensemble des 14 régions. Ils sont nombreux à ne pas vouloir manquer ce rendez-vous. Et Maria Tramé, à l'instant, nous arrivons au centre des expositions de Djamnyadjo, où le cortège du président Bassirou Diomaye Faye va d'un moment à l'autre s'immobiliser pour, euh, euh, euh, en tout cas, entrer au niveau du grand hall qui doit abriter la prestation de serment. Donc, les images en disent long, en tout cas, sur l'ambiance qui règne au centre des expositions de Djamnia Diomaria Dramé. Nous sommes enfin arrivés à destination et nous allons d'un moment à l'autre, en tout cas, passer le relais à Ibrahim Adjedou et son équipe pour ce qui reste de l'événement. Donc, comme vous le voyez, les images sont assez révélatrices. Euh, L'ambiance en dit long, en tout cas, sur la présence des invités qui sont nombreux à venir pour assister à cet événement. Donc, euh, Mariama Dramé, gis Konak, ko nag li nga xamante ne moom la ñu ki nga xam cortège bi nga cortège président Bassirou président Bassirou Diomaye Faye yegsi na moom la leen di dégmal nii léegi ah, euh, otoom nag léegi mu euh, gaare fi nga xamante ne nag moo di ci euh, bunt bi gis ngeen oto bi ngeen di gis ci la président bi daal di nekk dina wàcc léegi nag ngir daal di wutali fi nga xamante ne moo di le grand hall du centre des expositions de Diamniadio kon nag président Bassirou Diomaye Faye moi je wacc wàcc jamono ji may àddu ngeen di teewlu Mariama les images sont assez éloquentes en tout cas le moment est solennel le président Bassirou Diomaye Faye va d'un moment à l'autre euh, entrer au, niveau du centre des expositions de Diamniadio où il va procéder à la prestation de serment devant les sages du Conseil constitutionnel. Et pour l'occasion, c'est le modèle d'une salle de tribunal qui a été répliquée ici par l'organisateur Aziz Mbaye. À l'image, le président Bassirou Jomai Faye, qui est salué ici euh, par l'un des sages du Conseil constitutionnel pour euh, continuer en tout cas son chemin lui menant vers le menant vers le centre des expositions au niveau du Grand Hall. Ibrahim Djedjou, on va vous passer le relais. À vous. Euh, euh, waat ci kanamu conseil constitutionnel naka la fas yéene euh, yore réew mi kon Bassirou Diomaye Diakhar Faye agsi na fii ci centre des expositions bu Diamniadio euh, le président Badio Kamara Momoko et euh, euh, le ministre Mankar Ndiaye chef de protocole pour présidence de la République kon moom ngeen gis dirigé wu ci salle bi nga xamantene falaka gan yi ak militants yeeg sympathisants pour di xaar kon président mi voilà le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui vient donc d'arriver au centre des expositions de Diambiadio sur ces images, euh, vous voyez. Elle est accompagnée par euh, Monsieur M. Diallo, le ministre des Affaires étrangères. Et le président Badio Kamara. Voilà, le président du Conseil constitutionnel qui accompagne le cinquième président de la République avec euh, justement tout le dispositif sécuritaire requis en ces moments solennels. Et Bassirou Diomaye Faye, le président élu, le cinquième président de la République. Et dans la salle, ça commence à jubiler. Voilà, il passe juste euh, à côté de nous, juste à gauche. Et le président Bassirou Diomaye Faye, avec euh, un costume bleu, chemise blanche, il vient donc de faire son entrée au niveau de la salle, le salon d'honneur pour cette cérémonie officielle qui marque son investiture comme cinquième président de la République du Sénégal avec le président du Conseil constitutionnel. Ils vont justement se concerter une dernière fois avant la cérémonie officielle prévue dans cette grande salle. Voilà, les deux hommes sont là, le président du Conseil constitutionnel avec le président de la République, gardien de la Constitution. Et vous voyez, la salle est déjà très enthousiaste à l'idée de voir le président Bassirou Diomaye Faye. Et vous entendez la salle crier dès qu'ils aperçoivent l'image de Bassirou Diomaye Faye à partir justement des écrans qui sont installés dans la salle et avec le dispositif technique de live streaming. Je vous rappelle que vous suivez tout ça en direct sur la RTS et que les autres chaînes de télévision peuvent prendre le signal de la radio-télévision sénégalaise Rama Boye ay image yu rafet euh, ci gis-gis ndax nag euh, le plus jeune euh, président bu histoire politique du Sénégal nga gis ni tey mu jàkkaarloog ki nga xamante ne rek moom mooy le président Badio Camara xam nga loolu mu jiite conseil constitutionnel Ibrahima lii image yu rafet la ci taarixu politique gu Sénégal donc du yàgg mu dugg ci salle bi ñu jàpp rek ne salle bi moom tubaar fakàlla macha allah euh, kilifa yëpp euh, ñu ngi fi tew ak gan yi nga xam ne ñu ngi ci sous région bi. ñëw ngir teew xew-xew bu am solo am na ay candidat yi nga xamante ni bokkoon nañu ci élection bi euh, ñu ngi fi tew ñu koy ñëw accompagner wax deug yalla mu doon lu nga xamante rek lu rafet la ay image yu rafet la ñuy gis ni Ibrahima Sénégal Ibrahima Diam rek mo mo fi xaaj parce que tamit benn bop la kenn mënu ko xañ ñaar ñun ñep benn lañu gis nañu

de ce scrutin du 24 mars 2024, parce qu'il y a eu tellement de péripéties qui ont fait tanguer le navire, la perroque qui nous rassemble tous les jours autour de notre devise en peuple en but une fois. Mais le Sénégal a su se redresser et euh, garder la tête haute, parce que par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer comme turpitude, comme euh, situation difficile à gérer, le Sénégal a montré euh, quand il s'agit de se retrouver autour de l'essentiel, la paix. Le Sénégal reste ce pays-là qui n'a jamais failli justement à sa vocation. Et c'est pour cela que ce sont les institutions de la République aujourd'hui qui, voilà, qui sont honorées à travers euh, justement l'investiture de Bassirou Diomaye Faye Adam Barrow, président de la République de Gambie, qui fait son entrée au niveau du centre des expositions de Djamnyadjo xam nga ñu bëree ñu ngi koy rafetlu foo tourner message bu nekk jot nañ ko États-Unis France Allemagne dëkku Afrique yi foo tourner rek ñu ngi euh, jox Sénégal cër bi mu moom ñëpp euh, di rafetlu li nga xamante ni moo am dimanche bi passé ñu voté ci jàmm euh, le lendemain ku nekk xëy dem dox sa soxla parce que Sénégal comme ni ñu koy waxee war na dépassé sax ay mbirum élection yu jaxasoo wala yu indi coow wala fitna ci réew mi

Euh, kon nag loolu mooy mooy taaru Sénégal soo xoolee image yi ñii ñëpp ay opposants la ñu woon maanaam ay adversaires politiques Boubacar Camara ñi nii euh, nga seen fii de l'autre côté, Nyom Détiéfal, pour la coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. euh, les membres du gouvernement gis nañ fi ñoom ñëpp d'État Mbaye Ndiaye ñoom ñëpp ñëw le président de la l'Assemblée nationale le président Amadou Mame Diop mi ngi toog Ibrahima gis nañu le ministre Moustapha Ba euh, ministre de l'économie ministre des finances voilà ministre des finances mm. ñoom ñëpp ñi ngi toogandoo moom moom la moo tax ma ne la ay images yu rafet ngay gis fii ça c'est le Sénégal li moy Sénégal ñun ñëpp benn lañu euh jongante la woon jongante ba jeexna na ñëpp nañu joxante loxo jàppante ngir nag euh, luy avancer rew mi lu japp rek na xalé yi tamit ñu ngi xaar lu bari Ibrahima ci euh, le nouveau président est-ce que du le président Ousmane Sonko moy ñëw noonu Ibrahima en tout cas amna benen gan buy ñëw eh, il Mbalo. de la Guinée-Bissau. Ah. qui arrive au centre des expositions de Diamniadio. Voilà. La Gambie, le Burkina, le Mali et la Guinée-Bissau après le Cap Vert, le président des qui déjà installé au niveau des différents salons hein, d'honneur. Voilà. Le président, bah, mon bokk na si ñu gën a jege. nga soo Omar Sénégal soo Sissoko Sénégal soo ne Guinée-Bissau ñoom ñooy wax Embalo mais Mbalo, mooy Mbalo. si Sénégal maanaam santu pël Santou, voilà santu pël Sénégal Mbalo. loolu mooy wane ni Sénégal.

parce que qui est indi climat social bu apaisé lolu moy tax scrutin politique rek ci parce que politique dafa que ben temps rek vie socio-économique bu dëkk. liy doxal dëkk mais ça, su ne man def ne peut-être du ko xaar comme ni koy rek kenn warul xaar la si li nga Sénégal dox opération

Bassirou Diomaye Faye président ak ki nga président cour suprême euh, cour constitutionnelle Ousmane Sonko voilà à côté donc euh, du président Mbalo et justement du président de l'Assemblée nationale du Mali c'est une génération de politiques qui s'installe y a une image générationnelle Madame ngir Sénégal jëm kanam. légui nak comme que pouvoir bi dafa ñew ci ay ndaw. il faut que ndaw yi tamit woné ñu mëné parce que forcément ils seront mis à l'épreuve et il va falloir faire la différence par rapport à ce que le Sénégal a toujours connu et à ce que eux-mêmes ils ont toujours décrié Maintenant, ferré mais buñ leen dégg si naka su dul mhm. luy tax Sénégal ne jëm kanam ñu fekk fi lo xamante

élire ko président de la république cinquième président mu nekk ku gën a ndaw si président sénégalais. yi jàpp nañu ni ndaw ñi nañ ci gis seen bopp waaye aussi dinañ ci dugal seen loxo. dëgg la Ibrahima li wax léegi euh, am solo lool. Euh, ñu avons rek si image gis nañu le euh, sous-préfet bu Dakar euh, Plateau Djib Diallo di wax rek ne gis nañu aussi le gouverneur de Dakar Alassane Alassane Sall ak le préfet bu Dakar nous ñëpp gis nañ leen ci ci image yi ñuy ay personnalité yi nga xamante rek seen taxawaay am solo loolu ci capitale bu Sénégal gan yi batay Ibrahima ñom nga gis ni ñoy wa Maroc euh, di jàpp rek ne dama li wax dafa am solo. loolu président commission euh, union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest sénégalais mm-hmm. motax wa tax. UEMOA euh, mm-hmm. voilà mu doon di nga ñom ñëpp fi ñëw. Mm-hmm. institution yi nek nekk UEMOA ak institution yu nek euh nu tudu euh CEDEAO. Union africaine gis nga président Mahamat ñëwoon na fi sànq ñepp fi teew parce que Sénégal mo ayé Sénégal mo woté té gis nga li wax rek moy ndamu Sénégal wessuna rek tab wala fal président ndamu Sénégal ci pàcc bu nekk gis nga force de défense et de sécurité diplomatie Sénégal lu ñuy accueillir Sénégal lépp jaar yoon so gisee escorte yi nga gis auto yi nga xamné Sénégal mën na bëssam mën na téral kat te loolu lii day gëna rafetal image du Sénégal à travers le monde après tey to sénégalais France wala Italie wala Allemagne wala États-Unis wala fenen mm-hmm. soo gisee li mm-hmm. day tax respecté fi nga mm-hmm. ñu diaspora bi Sénégal dafa Sénégalais képp kuy doomu Sénégal continent bi dañ lay sénégalais au-delà de tout ce que l'on peut dire hein, sur euh, les valeurs de notre pays, il y a justement le président Doumbouya. Le général euh, Doumbouya excellent. De, la Guinée, la République de Guinée. Maman Axi. Mhm. Moi, il est wax sank dafa Afrique dafa sous région bi déjà faut commencer à être Il leader yoo quelqu'un ne kenn xamu leen woon kenn être sax peut-être nous engager, si les plus politiques voilà les plus... Euh, doxal madame maanaam ay dirigeants que ce soit sur euh, euh, justement décision du peuple avec des élections transparentes, inclusives et tout. Ibrahim, image bi image bu rafet la Machallah. allah. waaw du ma doon invité plaisir parce que euh, kenn xalaatul le général Tumbia euh, dina qui ci ci bis bu am solo parce que le bi avion yi di ñew, président yi ñew, mom gisunu ko won. si uh-huh. arrivé yi. Uh-huh. mi ngi and ak secrétaire général euh, ministère des affaires étrangères Maguette Guèye mu ngoog xam nga.

Eh, yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee eh, état bi moom eh, wax dëgg yàlla lépp la nga xamante ne war nañu koo def ñu ngi koy def ci fànn bu nekk suñu institution yi tubaab fakal macha allah dëgg nañu këj te ñu ngi doxalee nañu waree doxalee am nga loolu nag lekk na li nga xam dafay yombal lu bëre surtout organisation wu ay élection yaakaar naa kenn dootu ko jàngale ci waa Sénégal mën nañu élection yu transparente yu dal te du am benn fitna te loolu lañu ñu wane eh, ñaar fukki fan ak ñeent weeru mars bi le président général Doumbia eh, bu Guinée Conakry ngeen gis noonu muy ñëwanteeg gan yim fii fekk ñu jàpp rek ne moom mooy njiitu réewub eh, Guinée suñu mbokk guinéen yi Sénégal nag ak gine benn bopp la ndax gine ya yaa ngi fi di suñu ay dëkkandoo Eh, ñu nag saxante ay teranga yu am solo eh, yu nga xamante ni yàgg na ça fait des années Ibrahima waa Rwanda ñoo agsi noonu ba tey ci ci gan yi Ousmane Sonko ngeen gis noonu muy nuyonteeg eh, le général Doumbouya macha allah image yu rafet. Ousmane Sonko, c'est le président du parti PASTEF. Mhm. Il faut rappeler que le président Bassirou Diomaye a démissionné justement de son poste euh, de secrétaire général de ce parti-là parce que dans le projet, mhm. il est indiqué que le chef de l'État ne peut pas être un chef de parti ou être un membre du directoire euh, dans quelconque parti. Voici les membres du Conseil constitutionnel qui s'installent. Mhm. en ce jour historique pour euh, le Sénégal. Les Sénégalais qui ont élu Bassirou Diomaye Djahar Faye comme cinquième président de la République il va venir dans un instant rejoindre le présidium parce que la salle a été transformée comme euh, justement un tribunal euh, comme on le voit au niveau du Conseil constitutionnel et c'est là qu'il va prêter serment en compagnie justement sans doute euh, de sa famille, euh, de ses parents. On a vu tout à l'heure son père, on a vu également son homonyme euh, Joma Efei, hein, qui a été également interviewé par Ibrahim dans les éditions du journal télévisé. Et la salle est archi comble et tout le monde est pressé d'entendre euh, justement le cinquième président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, Rama, li ñu de wax Madame, rek du Sénégal moi, def élection si jàmm double si liggéey gi. Mhm. am nga chantier yi bëri chantier, ngi pétrole gaz waaye am na ak leneen war ko. Euh, gën a defaraat lépp lu jëm si mbirum wér gu yaram lu jëm si mbirum jàng li si université yi ak si école yi ndaw ndawaan yi infrastructure yi c'est vrai que euh, président Macky Sall def na si lu bëree si mbirum tali mbirum courant production énergie euh, gaz bi ak pétrole bi su ñëwee dina gën a jëm kanam mm-hmm. waaye chantier yi bëri na lool mm-hmm. je pense que formation professionnelle bi aussi xale yi am métier surtout parce que kuy sàkku voilà surtout formation professionnelle ñu gën ko yaatal ngeen nag mën a gunge ndaw yi tàggat leen ngeen ñu am métier ngeen nag ñu mën a am fu ñu suturloo ndax loolu xale ñu ngi koy xaar bu baax a baax ndax kenn ku nekk yaa ngi xaar li nga xamante ne rek euh, mën nga ci yëngu euh, ngir nag mën a teral euh, sa bopp teral say njaboot te ñu ngi koy xaar bu baax a baax ci le nouveau président moom mi nga xamante ne ndaw la comme ñoom di Bassirou Diomaye Faye. di nga chaise bu weex bi mhm. foofu lay toog. Mhm. moom de doon wane sànq. Ousmane Sonko. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. parce que euh, Pastef mom président euh, parti bi mom, mm-hmm.

la place qui lui est réservée. Voilà. Dans un instant, nous allons assister à l'entrée du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président du Conseil constitutionnel a demandé justement à Madame la greffière d'aller chercher le président Bassirou Diomaye Faye. Et vous voyez euh, sur les images de Sabassi Faye qui est juste à côté, voilà, avec euh, le chef du protocole de la présidence Mamadou Ndiaye ñii ñooy dem jëli président bi indi ngir mu serment euh, chef protocole de di Mamadou Ndiaye mi ngi leen di expliquer mbir yi ni ñu koy doxalee kon nag ñi ngi dem jëli ki nga xamante ne président Bassirou Diomaye Faye image bi C'est euh, ginnaaw écran bi lan ngay gis gaynde ak photo Bassirou Diomaye Faye xam nga emblème au Sénégal gaynde la et dans un instant le président Bassirou Diomaye Faye et ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont faire entrer avant celle du cinquième président de la République du Sénégal. Wa gan yi ñooy njëkk dem dugg ci salle bi installé wu ba paré gis nañu ne euh, dal mam yenn ci membre conseil constitutionnel génn nañu ngi dem nak jëli euh, le euh, nouveau président de la République légui nak gan yi bu ñu duggé ci salle ba installé wu ci ngeen di gis nak le président Bassir Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko moy dugg ci noonu ci ci salle bi. Euh, gunge gan yi ba ñu toog su ko defee nag euh, Bassirou Diomaye fay ànd ak euh, membre conseil constitutionnel ngir dem nag toog ci place ba ñu ko gardeel kon ngeen gis noonu ne njiitu réew ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw ak représentant yenn réew yi nga xam ñoom ñoo ñëw euh, ñoom ñoo dugg si noonu euh, ñooy dem toog euh, si seen place après le président Ousmane Sonko tamit toog ci place am léegi nag waa conseil constitutionnel yi nga xam ñoo ngi nii génn ngir jëli Bassir Diomaye Faye ñooy ànd ak moom comme ça mu dugg nag toog ci place bi ñu ko gardel Ibrahima. voilà Rama place Bangok mooy chaise bu weex bi fa la président Bassirou Diomaye Faye du toog jàkkaarloo ak euh, juge yi suñ ko joxe kàddu pour me prêter serment après muy loolu alors ñaari soxnaam yaa ngoog sal baa ngi tàccu Excellences, Messieurs les chefs de délégation des pays amis, les nations partenaires du accès.

du yàgg mu génn ñu ngi koy xaar. dama ne loolu yëpp ci tradition Sénégal la am benn wala ñaar wala ñett ñetti soxna ku mu saf rek euh, nga defee ko noonu kon nag euh, dans un instant en direct sur la RTS l'entrée du cinquième président de la République du Sénégal vous avez vu le président de la Mauritanie, euh, Mohamed Oulgazouani, Adam Barro de la Gambie, Amaro Malo, Sissoko de la Guinée-Bissau. Et vous avez vu ce public très enthousiaste. Euh, voilà, Osman Sonko, ses épouses, euh, mais également Bassirou Diomaye également, qui est là. Et L'ovation de la salle à chaque fois que l'on cite le nom de Bassirou Voilà. <laughs> Il y aura une grosse ambiance euh, ici à la salle des expositions à chaque fois que l'on montre l'image de Ousmane Sonko. Vous allez voir euh, dans un instant arriver le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, euh, et le, maître de cérémonie, hein, Momoy mooy le président de oh, présenter Mangok, yi oh, euh, euh, armée sénégalaise la nek cérémonie armée Madame journée des forces armées à Kieneni. i xew am armée Amna parce que Ibrahima dama am yaakaar bu président bi duggé rek cérémonie bi fay commencer. Na la moo tax ñuy ñu jëlee devant. présenter gan yeeg la ta président bi di dugg ci. Mangoog su ci limbi. après si lañuy jall ci cérémonie officielle bi. Ibrahima nag euh, di coupe Mamadou Doumbia bi vraiment neex nañu trop macha allah wax dëgg yàlla. waaw mais xam nga fi ñi fi teew yëpp ñi fi dëkkandoo la ñu wax dëgg yàlla. ñi fi teew yëpp dañ fi am place xam nga Cap Vert mënoo mënoo wax tudd Sénégal te doo tudd Cap Vert. dëgg la Gambie wax euh, waxati noppi. Guinée bi ngay wax ni Guinée Bissau Mali benn la. benn la colonisation moo ñu. indi lay jafe-jafe Sierra Leone bii ngay gis sax ay ay ay mbokku pël yu bëri ñu ngi fa ay mbokku Sénégal Burkina Faso kenn waxatu ko su bëri si jën yu consommé Sénégal lay jógee ak yeneen yeneen yeneen yeneen yoo xamante ne. mais Ibrahima am na yu bëri Côte d'Ivoire kenn waxatu ko soo waxee Côte d'Ivoire wax Sénégal si lu ñu bokk si Sénégalais yi fa nekk bëri lool soo demee Treichville wala yeneen dëkk yi maanaam Sénégal si boppam moo nekk dëkk boo xam ne. monsieur Omar président de la commission de la CDAO, et monsieur Abdoulaye Diop président de la commission de l'UEMOA. J'ai enfin à signaler la présence parmi nous du corps diplomatique accrédité au Sénégal de nombreux invités de marque, y compris des membres du secteur privé, société civile et d'autres catégories socio-professionnelles.

suñ fi teewee tey day gën a wane li ma doon wax rek mooy dooleel Sénégal te loolu dafa am solo maanaam fexe ba wane ni Sénégal mën na dajale Afrique. te loolu la je nekk di wane nii parce que Nigeria, su teewee Côte d'Ivoire teew. Mhm. na Mauritanie teew Mali teew Guinée les deux Guinée Guinée Bissau Guinée Conakry. dara desatul wax dëgg yàlla li wane na ne eh, waa Sierra teew macha allah li eh, wane na Sénégal mën na dajale réewu Afrique yëpp ci réew ci eh, réew mi ñu nekk di Sénégal te it Sénégal mat nañu mat ngoo xamante ne rek mën nañu comme ni ñu ko wane

gère la transition démocratique. Ça se passe. Moins de bruit. Euh, ça se passe comme si c'était ailleurs dans un autre pays africain. Parce que le Sénégal est une référence. Le Sénégal, c'est le pays référence en matière de d'autres pays ont suivi Cap Vert léegi bokk na si dëkk ñu gën a ràññee si démocratie kon euh, président Nigéria moo agsi nii di dugg si salle bi ànd ak euh, protocole présidence de la République du Sénégal am na solo loolu souhaiter la bienvenue ñëwam am na solo ñëw njiitu réew yëpp am nañu solo ñi nga xam ne sax gis nañu ne yónnee nañu fa seen ndaw ndax président bu Rwanda ñewul waaye téwal nañu ko fi xam nga lool dafa nek lu nga xam rek lu lu am solo la Sénégal ci boppam moom moo ubbeeku ci ci réew yépp euh xadal réew yépp kenn ku si nek am nga fi am nga fi place surtout jamono yu melni nga xamanteni euh, dañuy wane lool ouverture bu mag euh, ngir nak ñepp ñew téw euh, fekkee li nga xam ne du am solo la ci histoire politique bu Sénégal du yàgg euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina génn toog ci salle bi euh, ngir nag jàkkaarloog waa conseil constitutionnel ngir waat naka nar a yore réew mi. Ibrahima mu nag le président Tinubu bu Nigeria waaw phrase boobu kan. le président Bassirou Diomaye Faye phrase am bi ñuy xaar ak am solo. mooy phrase waat bi. ak ah. am solo phrase bu am solo la. Matar Diop euh, ah. vice-président de la Banque euh, mondiale et vous avez mm-hmm. vu. le président Bola Tinubu du Nigeria qui a fait son entrée tout à l'heure. Allez, euh, dans un instant donc, vous allez assister en direct sur la RTS. Bokini Teoulou à l'investiture du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Parce qu'après lui, sur cette loi, sur les palais de la république drapeau yi nekk ci palais tout le président bi initial yi lañ comme Macky Sall dañuy def MS à partir de tey dañuy jël initialu Bassirou Diomaye Diakhar Faye def loolu mooy wane ni moom la ñu dénk raaya réew mi bi gën a mag parce que drapeau Sénégal moo ñu tënk ñun ñëpp mooy tax ñu. ràññee drapeau bu ndaw bi Ibrahima. bu topp ci bu mag bu ndaw bi ak bu mag bi. bu ndaw bi bu ndaw bi la bind turu. président bi xam nga bu ndaw bi initial dal daal bu ndaw bi. Mhm. moo nekk ci suuf. Mhm. loolu mooy turu président bi. Mhm. waaye bi ci kaw mooy Sénégal maanaam loolu mooy wane ni Sénégal moo gën jëmm yi. moo tax tur bi di nekk si mhm. drapeau bu ndaw boobu su voyager dañ koy wàcce mhm. loolu mooy wane mbir mi kon mhm. Sénégal voici donc mesdames et messieurs en direct sur la RTS l'arrivée de son excellence le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye entouré justement des membres du Conseil constitutionnel, des greffiers, qui vont venir l'installer dans la salle du centre des expositions de Diamniadio en ce 2 avril 2024. Le Sénégal investit son cinquième président de la République du Sénégal, ah, bah, Bassirou Diomaye Dakhar Faye jamono Je am le plus jeune euh, président de l'histoire politique au Sénégal 44 ans le am n'y a fait qu'attaque niente De son excellence Bassirou euh, Diomaye Djahar Fay, du juddu le 25 mars 1980 ca a ci diwaanub euh, Thiès voilà Rama Boy fu le moment est solennel vous êtes en direct sur la RTS le 2 avril 2024 le Sénégal investit son cinquième président de la République. Vous allez entendre le président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Badio Camara, qui va donc ouvrir la séance. Tout le monde est en place. Monsieur le Président de la République, soyez le bienvenu dans cette salle aménagée spécialement pour recevoir l'audience solennelle de votre prestation de serment de président de la République. Madame le chef du greffe, Veuillez donner lecture de la décision du Conseil constitutionnel proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Merci, Monsieur le Président. Prestation de serment et installation de Monsieur le Président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024 portant fixation de la date de l'élection présidentielle, vu le décret numéro 2024 691 d'ici mars 2024 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2 E 2024 du 20 janvier 2024 arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 4E 2024 e du 20 février 2024 modifiant et arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. Vu la lettre numéro 181 2024 PPCAD du 28 mars 2024 du premier président de la Cour d'appel de Dakar président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès verbal des résultats provisoires de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Vu les procès verbaux, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote et des commissions départementales de recensement des votes. Proclame. Article 1er. Monsieur Bassirou Diomaye Diarra Faye est élu président de la République du Sénégal. Article 2. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Merci, Madame le euh, chef du greffe du Conseil constitutionnel. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de Teranga. À ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du sceau de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature à altérer la crédibilité du scrutin n'ait été notée. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosités exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande mais quel est donc votre secret De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en dix jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix. Le président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notées à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît et dans un délai record a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos deux mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un troisième mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes puisqu'elles sont visibles comme ce magnifique centre des expositions de Jamnado qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au palais de la République, avant même la proclamation des résultats définitifs, témoigne de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit. A. En application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamer la victoire de M. Bassirou Diomaye Djahar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont à première vue l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui dispose le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses, entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État des pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités. Ses voeux de succès et ses chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis, et militants qui certainement vous ont accompagnés jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple Placez en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président de la République, de la Faye, veuillez lever la main et prononcer la Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. pour Bassero euh, Diomaye Faye, cinquième président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient donc euh, de l'installer dans ses nouvelles fonctions. Il sera le garant de la Constitution, président de la République, chef de l'État du Sénégal. Et il il devra justement, comme l'a rappelé le président du Conseil constitutionnel, M. Badio Camara, de répondre aux aspirations du peuple avec tous ces espoirs que nourrissent les jeunes du Sénégal, jeunes hommes et femmes du Sénégal, qui donc ont participé à son élection. Et vous le voyez sur ces images, les membres du Conseil constitutionnel qui viennent le saluer, saluer Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cinquième président de la République. Dans son discours, le président du Conseil constitutionnel lui a donné trois conseils. Éviter l'ivresse de la puissance, les démons de la division et se rappeler toujours, constamment, de la main de Dieu qui aujourd'hui lui a permis de présider aux destinées de ce si grand pays qu'est le Sénégal. Konna Boy, président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son excellence, est définitivement installé dans ses nouvelles fonctions. samp nañ ko ci euh, liggéeyam bu bees muy njiitu réew Sénégal di juróomeelu bi yoon euh, bi ñu koy amal mu nekk nag moo gën a ndaw ci njiitu réew yi fi jot a am yëpp ci taarixu politiku euh, Sénégal Ibrahima xam naa ni day fotondoo ak waa conseil constitutionnel ñu jàpp rek ne Ibrahima kilifa diine yi tamit ak kilifa aada yi tam teew nañu fi te teewal nañu fi ku baax ku tedd ku sel ku ci Touba Serigne Fallilou Mbacké son bu moo ko fi teewal kon nag ñu jàpp xéewal sëñ Mountakha mooy ku baax ku tedd ku sell ku ci Touba sëñ Mountakha Bassirou Mbacké kon ñu jàpp rek ne tamit euh, kilifa diine yi ñoom it kenn ku si am nga ku la teewal tey ci bis bu am solo bi ci euh, ah, ah, ah, ñoom ñoo yor ñaan yi ñoom yor ñaan macha allah da leen di ñaanal ñu yàgg fi te ànd ak wér di ziarale tamit sëriñ Abdou Samad mu sañ son yu bu ñu ngi koy ziar ak sëriñ Cheikh Say euh, mu sañ son yu bu nga xam ne mooy xalif bi kon nag mu ngoog président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy juróomeelu président de la République du Sénégal euh, le président Badio Camara conseil constitutionnel ñu mu ko euh, bu Ibrahima euh, séance bi levé ko mais légui da fay daldi dem palais ba fekk fa ki nga président Macky Sall ñu li nga président constitutionnel euh, conseil constitutionnel moom si boppam Delon na président Macky Sall engagement bi mu bi mu jël bi mu am élection yi si dir bu gàtt ñu mën ko def lépp jaar yoon amul contestation euh, ki nga xamante ni Mohamed Makhtar Cissé ministre de l'intérieur euh, conduire scrutin bi mais finalement Bassirou Diomaye Faye nek président de la République ñu delloo ko mom ak président Macky Sall président conseil constitutionnel Mokonon ko doon fàttali léegi ni seen taxawaay conseil ak dalal bi mu dalal a fait un palais avant même ñuy joxe résultat définitif du conseil constitutionnel parce que nous rek euh, ñoo yore quatre gu mujj gi si le élection laata loolu président Macky Sall dalal na ko pale ñu waxtaan ñu

de notre programme qui se déroulera comme suit. Tout d'abord, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre national de Lyon et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du Grand Maître de l'Ordre national de Lyon. Ensuite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, prononcera son discours d'investiture. À la fin de son adresse, Monsieur le Président de la République recevra dans l'ordre les félicitations du président du Conseil constitutionnel et les membres de Mesdames les Premières Dames, de leurs Excellences, Messieurs les chefs de l'État, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, des chefs de délégation et enfin des présidents de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. À l'issue de cette séquence, Monsieur le Président de la République va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. La revue du détachement mettra fin à la cérémonie de prestation de serment. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'échappe de Grand Croix de l'Ordre national du Lyon et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du grand maître de l'Ordre national de Lyon. Voilà donc euh, le cérémonial qui se poursuit. Le président de la République du Sénégal, Bassio Diomaye Diakhar Faye, en compagnie de son Excellence Mamadou Ndiaye, chef du protocole de la présidente de la République, avec le grand chancelier le général Maïsagnan, qui vont procéder justement à l'autre aspect de cette cérémonie officielle. Il va recevoir donc euh, les sceaux de la République à travers ce collier que Ibrahim nous a présenté dans le journal du grand maître de l'ordre national du Lion. Parce que c'est ça la tradition républicaine. Et dans un instant, ce sera donc Feira Maboy. waaw muy càq ba nga xamante rek euh, ki nga xam grand chancelier bu ordre national du lion di le général Meissa Niang moom moo ko euh, la àndal sax euh, Ibrahima ak ñi nga xam ay collaborateur am lañu maanaam ñu bokk ci cabinet Eh, dinañ dem nag eh, takkal ko ko waaye cérémonie bi loolu jeexalu ko de Ibrahima foog mu dellu siwaat tamit eh, ndax nag soldat si foog ñu delloo ko njukkal bu baax a baax nu jàpp rek ne daal mën nañu wax ne daal cérémonie bi li koy jeexal mooy bu pare ci lii ñi nga xam ñoo fi teewal institution yi nekk ci réew mi dinañu ko ndokkeel comme nuñ ko waxee ak gan yi nga xamante ni ñoo jóge seen réew ñoo teewe xew-xew bu am solo bi dañu ko ndokkeel ak ñi nga xamante ni rek ay kilifa lañu euh, buñ ci noppee nag euh, soldaar si daal di ko delloo njukkal mu soogay nag jeexal xew-xew euh, waat bi nga xamante ne rek waat na ko léegi ci kanamu conseil constitutionnel. waa xam nga lu am solo Rama Boye mooy république Sénégal benn la. Mhm. réew mi benn la. moo tax ji nga sécurité bi ñoom ñëpp ànd jox ko cër. mais au moment, tax force de défense et de sécurité sur la posture républicaine euh, qu'ils ont l'armée la gendarmerie la police euh, les sapeurs-pompiers les eaux et forêts la douane euh, le service d'hygiène militaire paramilitaire dans deux jours nous allons célébrer le 64e anniversaire de notre indépendance ce qui veut dire beaucoup de choses pour sans doute cette euh, jeune génération d'hommes politiques qui prend le pouvoir aujourd'hui à travers Bassirou et Diakhar Et tout à l'heure, nous annoncions également que le président du Ghana, Nana Akufo Ado, est bien présent dans la salle, de même que le Premier ministre Sidi Kaba. Ils sont tous là pour euh, assister à cette euh, cérémonie officielle qui consacre l'investiture de Bassir, Bassirou Diomaye Djahal comme président de la République du Sénégal. À partir de maintenant, d'aujourd'hui donc, il sera installé dans ses nouvelles fonctions. Et le président Badiou Camara tout à l'heure rappelait ce qui s'est passé juste avant cette élection, les péripéties, ce qu'on a connu avec euh, ses suspicions sur le fichier électoral, sur euh, le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il a rappelé qu'il n'y a pas eu de crise institutionnelle au Sénégal. Après, euh, justement, que des députés de l'Assemblée nationale aient voulu, euh, justement, enquêter sur ces supposés actes de corruption contre certains membres de ce Conseil. Et certains, par honneur et par dignité, ont dû démissionner. Il a rappelé que le Sénégal reste le Sénégal. Ce pays où l'électeur est le seul maître du jeu quand il s'agit d'élire une autorité politique. Il a rappelé encore une fois cette sagesse de tous les chefs d'État du Sénégal qui ont toujours respecté les décisions du Conseil constitutionnel ñoom musuñu am jafe-jafe ak euh, président yi fi nekk yi fi ma sa nekk ndax décision yi mës jël yépp ñoom président yi dañ ci tënku ak coow li ni mu bëri avant élection yi ak yépp mi ngi fàttali ni ñoom duñu ñu nekkee seen ay xarit yu nekk bitim réew parce que soo nekkee juge wala magistrat wala journaliste nga am ay xarit feneen ñoo xam ne yéen a jàngandoo mi ngi fàttali ni ñooñu ñëpp dañ leen di ne Sénégal la lu ñu jaaxal mooy saa ñu demee bi foog ne gaal gi dana suux si mbirum politique ngeen jógaat nekk benn toog waxtaan ba jubóo Sénégal pays de dialogue c'est ju juumuloon ndax dialogue am na fi avant élection yi di am ñii d'accord si lii ñi bañ a d'accord si lii bu ñu demee ba si biir président Macky Sall xam ne lii tënk ko si élection ñu def ko kuy gagné gagné moo gën a wóor amul ay laam-laame troisième mandat wala ay élection du am wala ñoom it seen tey Président du conseil constitutionnel fàttali na administration sénégalaise ak ñi nga gérer élection et Sénat avec une justice neutre et indépendante parce que tey tu tamit fàttali sénégalais justice bi nu mu c'est njaxanaay loolu koy politique C'est loolu dafa parce que nous avons une institution judiciaire du troisième pouvoir dans un système démocratique, institution bobu mm. dañ mm. ñom aussi ñu gën leen ñaax gën leen ñaanal ñu def seen liggéey ci anam yu Le parce que de dafa dafa 10 juger dafa 10 nek président de la république dafa 10 hmm. peut-être que ça bokk ni ci liggéey yo xamantene so amé deglu rek ak setlu mën na nek lu yomb ci yow hmm. motax président neko

ñi nekk ci région Sénégal yi ñi nekk ci village yi nekk ci dëkk bi nekk ci administration sax yaakaar ci yow ma ne ko moytul les démons de la division maanaam seytaane yooyu nga xamante ne tàggale rek tàggale féewale lañ fi nekkee parce que lu bëre soo nekkee président rek yàlla may la cër boobu da ngay commencer am ñoo xamante ne dañu lay indil yeneen i façon jikko motax président bi agsi na di grand chancelier moo koy xaarandi nii ngir takkal ko li nga xamantene moy woné ni mom tay jilé sol na costume président de la République du Sénégal ma ngoog. Je voudrais respectueusement inviter lii le général de corps d'armée, grand chancelier de l'ordre national du Lyon à venir remettre à Monsieur le Président de la République, le collier du grand maître de l'Ordre national du Lyon. Voilà, le général Messignon, grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, qui va donc se rapprocher du cinquième président de la République, gardien de la Constitution,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 Bassirou Diomaye Tchahar Faye, président de la République du Sénégal, de prendre la parole pour son discours d'investiture. Les ovations de la salle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 discours du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar après sa prestation de serment en direct du centre des expositions de Djamnyadjo. Il a pris l'engagement d'être le garant de la Constitution. Un Sénégal qui aspire à beaucoup plus de souveraineté. Au Sénégal où la justice sera indépendante au Sénégal qui pourra chaque jour travailler pour sa prospérité. Et c'est ça que le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à faire

sakku ay ay ay finalement en de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy dalal ay Sénégal ñoom ñooy ñëw benn kenn kenn ñëw nuyu ko voilà président Mauritanie di président Union africaine Mohamed Ould El Gazwani, moom mooy euh, njëkk nuyu ki nga xamante président Bassirou Diomaye Diakhar Fay mi ngi fàttali aussi jiitu réew Mauritanie mi ngi fàttali aussi ni mu nammee liggéey mhm. pour que Afrique nekk continent mhm. une Afrique de progrès comme il l'a dit nekk continent boo xam ne day gën a jëm kanam gën a soqaliku ba ngoog président Gana Nana Akufo-Addo moom mooy euh, ñëw

royukaay la si Sénégal Madame, tey jii représenté yi nga après les indépendances et après et après Madame 1985, bi di le pouvoir bi si lay 44 ans après mu sommes président de la République du Sénégal Madame, pare doole si

Oui, c'est le cadet hein, ah. des présidents élus dans ce continent africain et il vient du Sénégal et c'est tout à l'honneur de notre pays parce qu'il l'a rappelé tout à l'heure mm. au-delà de son élection c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur mm. de ce scrutin du 24 mars 2024 jot nañ ci waxtaan ak ñaari nit. Mhm. Euh, bon comme on dit Sénégal foo mënti nekk war nga ko mën a liggéeyal muy. Mhm. ku nekk euh, Manakhoune wala si diaspora bi fële te Tokyo ñu lay nuyu Sénégalais yi nekk foofu. États-Unis États-Unis euh, wa Italie wa France ñoom ñëpp macha allah. voilà Europe Amérique xam nga Sénégal ak drapeau président Guinée Bissau président Guinée Mamadou Doumbouya nee naa la invité surprise bi Ibrahima waaw.

président Cap-Vert. Le président Neves qui vient également saluer le président de la République du Sénégal. En direct sur la RT, ces images euh, sont les images de l'investiture du président Bassirou Djoma Djahar Fay, le président du Nigeria, le président Tinubu. Vous solo nii sa xel dafay dem ci Olusegun Obasanjo xam nga nii la solo. waaw Nigeria Nigeria xam nga lui il est devenu observateur je pense. oui ci affaire euh, élection yi. président président des des observateurs africains. son excellence monsieur Tchemoko Meye Kone. vice-président bu Côte d'Ivoire muy man mon ancien gouverneur BCAO yàgg Dakar fii nekk ci siège bi mais président Alassane Ouattara dans ko def vice président yebal Kofi, fii mu ñëw représenté ko investiture euh, président de la République du Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal voilà la même famille hein, mhm. qui se retrouve euh, et c'est pour cela qu'on les a laissés euh, gagner la Coupe d'Afrique tranquillement. Le président de l'Assemblée nationale, euh, voilà, du Mali, Diao, qui vient saluer également. Le président Bassirou Djama Quand il parle de souveraineté, c'est dans l'ordre normal des choses dans cette Afrique. Parce que de plus en plus, on sent que les peuples africains ont besoin de montrer qu'ils peuvent se prendre en charge avec des leaders à la hauteur de leur mission et des, des attentes. On a reçu tous des Mali, des Gaïtatou, Guinée Gaïtatou, parce que dafa mel ni dafa am message bu ñuy lancé Burkina Faso. pour wane ni Afrique un na demal boppam. Mhm. teewul nag dinañu liggéey ak. Euh, puissance puissance étrangère yeneen dëkk yi mënul ñàkk loolu normal Bassirou Diomaye président de la République euh, fàttali na ko sànq ci discours ni mënul mënul nga ak Yenen i Son ci Afrique ak ci biti yeneen continent premier ministre de la République du Rwanda premier ministre Rwanda am na nga xam ne bu ci formé sénégalais yi dinañu mën a demal euh, l' essentiel rek moy euh, nañ leen nag tagat bien sûr hein, parce que xam-xam. xam-xam du italien. Mm-hmm. du américain. du sénégalais. xam-xam du japonais. xam-xam nit nit moko mom nit lañ ko jagleel la ko sa borom jagleel. kon lepp lu nit meuna def rek. borom mën mën na ko def. su ko tege ci condition yi tax mu meuna a sàkku xam-xam. ba pare jeufandiko xam-xam bi. Mm-hmm. ut si mais paré di dundal xam-xam comme kilifa yi ñu mag yi nuñ koy waxe kilifa diine mhm. na xam xam da fay am jari té lolu donc dans dans son discours tout à l'heure président conseil constitutionnel fàttali na génie espoir bi ñu am si mom mom aussi néna na def na def katanam pour mëna a euh, moom ka jox na conseil am solo ka jox na conseil yu am solo parce que li ñuy wax ci xam-xam man ay tubaab bi nu mo amatu monsieur yooyu waxu xewi la tubaab bi nit la mooy créer avion africain ay nit lañu ñu mën nañu créer avion sur les nexé mën nañu créer ay auto mën nañu transformer produit yi jógee Afrique c'est vrai que ñom occidentaux yi seen technologie mo gëna kawé tay so bëggé bëggee liggéey si pétrole faw nga woo leen mhm. soo bëggee avion faw nga woo leen soo wala nga dem jàngi fa Monsieur Robert Doucet, mm. ministre des affaires étrangères. de président commission union africaine mondiale, de et puis lii wane président de la république du Sénégal 44 ans. Djang mm-hmm. il a connu des échecs parce que commissaire de police le Bogondec. Mm-hmm. monsieur Omar Ali Touré président de la commission de la mais e des impôts et domaines. kon xam nga yooyu yëpp day wane ni dara jombul doomu aadama. walla surtout sénégalais. sénégalais Ibrahima lu mu bëgg doon mën koo nekk.

voilà, qui dirige euh, cette instance euh, sous-régionale, une institution qui travaille pour l'intégration économique euh, et monétaire dans la sous-région ouest africaine, Abdoulaye Diop, donc, qui salue le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. monsieur le président de l'Assemblée nationale Monsieur dara jomb ñu. suñu mënulee dem si yenn mbir nek et monsieur le président de l'Assemblée nationale Amadou Mam Diop. Ibrahima mu félicité voilà. mooy ñëw président de la république. ay institutions yoo xam ne faaw ñu liggéey faaw au liggéey waaw mm-hmm. Mm-hmm. le pouvoir législatif. et le mm-hmm. pouvoir exécutif voilà mon nga juge ñoo ko installé. mais après ñoom dañuy dem. c'est seen place jàpp Sen ñaambur. Ibrahima Aminata Mbengue Ndiaye ñëw au conseil des collectivités territoriales. Voilà, la Présidente. troisième institution mhm. du Sénégal. ñoom ñëpp teew nañ fii parce que dañu respecter protocole républicain gis le président Bassirou Diomaye Faye lu mu def dafa jóg dem fekki ko. ah oui oui comme que président Aminata Mbengue Ndiaye waaw ma ngoog comme que dafa am tuuti jafe-jafe. Mhm.

ñoom ñaan ñëpp ay inspecteurs des impôts xamante nañu baax liggéey nañ fa euh, ah. daje nañ fa ñoom voilà Sénégal nag bëri na ay inspecteurs des mhm. impôts ay domaines yuy def politique de plus en plus voilà du moom Madame, Monsieur, honorables invités c'est des gens qui se connaissent. C'est comme euh, Amodouba, Ousmane Sonko, Abdoulaye Diallo, Cher, bah, ancien directeur général également des impôts et domaines, qui est directeur général de la Banque agricole actuellement. C'est des gens qui se connaissent, c'est des personnes qui se connaissent, qui ont travaillé à la direction des impôts et domaines pendant des années et qui ont contribué à essayer cette institution euh, au plus au sommet des régies financières

la mhm. garde présidentielle ñoo géré. Le mhm. protocole de garde présidentielle géré. wa mais euh, waaw ñom dal dañu bu am solo def. président bu ci da nga doon wax euh, suñu force de défense et de sécurité yi seen lool ci mm. comme soldats suñu gendarmerie police. Euh, sa pour pompier waa euh, douane wax dëgg yàlla seen euh, taxawaay ci réew mi am na solo lool te ñoo ngi nag doxalee seen wàll ci waar bi comme nuñ ko waree doxalee ak nag xarañte gu mat sëkk ànd ak dal nekk nag ay républicain yu mag a mag mag a mag xam seen réew xam seen waa réew xam seen liggéey te di ko doxalee ci anam ñu mu gën a rafetee ñooñ nag ñoom tout le temps saay bu ñu nekk ndax duñ leen gërëm ndax seen liggéey la ñuy def waaye dañ di ñaanal yàlla gën a yàggal seen taxawaay muy kilifa yeeg kilifa yi nga xam ñoo nekk ci armée bi kilifa yi nga xam ñoo nekk ci gendarmerie kilifa yu police bi yeeg waa sapeur pompier yeeg waa douane seen liggéey am na solo lool rafetlu nañu ko loolu macha allah dañ leen di ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay gën leen am may nag doole eh, ak gën a yokk seen xam-xam ba nu gën a mën a servir seen réew am na solo loolu kon nag séance bi comme dañu ko levé woon dañ doon xaar rek eh, ñi nga xam ñooy gan eh, it njiitu institution yi daal son excellence le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye léegi nag euh, ay soxnaam it ndokkeel nañu ko euh, bi lolou wéy nak ñu yewi ñi nga xamante rek ñoy gan yi en attendant mi ngi ci salon d'honneur bi nga xamante rek fofu la ñu ko jagaleel mi ngi foofu ak yenn gan yi di waxtaan ak sa fonté ak ñom après nak ñu xol euh, suite bi euh, Ibrahima euh, ñu xol lan mo dess ci li nga xam cérémonie mais je pense que soldats si dañ ko wara dello ñukal la fa cérémonie bi di ba voilà gis nga ñoo ngi ni moy musique principale des forces armées On ñu ko delloo njukkal laata nag muy dem fële ci palais de la république fek fa président de la république Macky Sall voilà, moi euh, Lindon Warleck euh, et on voit euh, justement les autorités de la République qui viennent justement participer à cette, à cette cérémonie officielle. Vous avez la musique principale des forces armées, vous avez le détachement également. Un détachement, je pense, du bataillon des paras. Ils sont, ils sont là prêts à rendre les honneurs au président de la République du Sénégal, euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et euh, avec tous les invités qui sont venus aujourd'hui, nous avons sept chefs d'État et des chefs de gouvernement, une quinzaine de personnalités qui sont venues assister à cette cérémonie d'investiture. Mounek Lougat, euh, sobre Madame et puis euh, Akwa wa ay le yu conseil constitutionnel yëkkati qui est le président de la république des Bassirou Diomaye Diakhar waaw euh, xëy na cérémonie bi vraiment gàtt na wax yi gàtt na waaye wax yu am solo la te bëri jàngat euh, surtout discours président euh, Badio Camara jiite conseil constitutionnel yëkkati na la kàddu yu am solo jagaleel ko président de la république président de la république tamit comme ni ma ko waxee rek nee naa discours bu bu bu responsable la génn ci lamiñu ko responsable waaye dugg ci nopp ñu responsable yaakaar naa ne discours bi am na solo la te bëri bëri na ay njàngat en tout cas euh, am nañu si yaakaar ndax nag dal na tey nag tey it am na yar te wane na ko ndax nag euh, image yi ñoom ñooy waxal seen bopp na gis nañu gin nga xamante ne def na ko euh, ci diggam ak mën nañu wax sax yaayam la muy madame la président du conseil des collectivités territoriales donc am na solo lool en tout cas waxtaan bi tey liñ ci mën a jàpp rek mooy yaakaar war naa mën a judd ci ab ndaw bu am ñeent fukki at ak ñeent waaye nag Sénégal yëpp Ibrahima nañu ko jàppale

En fait, euh, en français, on va dire que les choses sérieuses commencent euh, aujourd'hui. Après euh, les engagements pris, après avoir sollicité les voix des Sénégalais, 54,28% des suffrages valablement exprimés pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Après ces prestations de serment, après cette campagne électorale, après et après, il va falloir résolument se tourner vers euh, les préoccupations du peuple sénégalais dans sa diversité et que tout le monde puisse croire qu'il est possible de faire de ce Sénégal ce que nous voulons qu'il soit, un pays uni dans sa diversité, mais un pays également où euh, les institutions sont respectées et un pays où également Jola couleurs Serer Manjac, Mancagne, Sonégué, que sais-je encore, toutes les ethnies pourraient travailler pour que ce Sénégal reste un indivisible. Bonjour mon frère Toussaint. Euh, c'est un grand jour sans doute que vous vivez avec émotion. Est-ce que on peut recueillir vos premières impressions par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui Effectivement, c'est un grand jour, un grand jour pour la nation sénégalaise, mais un grand jour pour l'Afrique. Euh, encore une fois, le, Sénégal a démontré à la face du monde que nous sommes une grande nation. Une grande nation où nous savons passer à l'essentiel. Et aujourd'hui, la prestation de serment du président Bassirou Djahar Faye redonne l'espoir à tout un continent. Et vraiment, c'est avec euh, une grande émotion que nous avions assisté à cette belle cérémonie de prestation de serment. On a vu dans son discours le président Bassirou Diomaye Diakhar parler justement dans ses engagements de la question de la souveraineté, dans une Afrique en progrès, stable et pacifiée. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport à ces premiers mots Effectivement, euh, nous sommes très très très très rassurés. Euh, aujourd'hui, euh, nous avons besoin d'une Afrique souveraine, d'un Sénégal souverain, mais aussi très stable et, dans la paix. Je pense que la paix qu'il incarne euh, est un élément essentiel. C'est le même moteur d'un développement. Il ne peut pas avoir de développement sans paix. Et le président a eu à vraiment s'apesantir euh, euh, sur, cet élément de langage qui est de faire un Sénégal pacifique, un Sénégal où les Sénégalais vivront dans l'harmonie. Mais surtout, il a insisté aussi sur le besoin de souveraineté. De souveraineté, bien sûr, notre chère nation, volonté du peuple africain dans un monde aussi apaisé, dans un village planétaire. Merci Toussaint Manga. Merci Vous allez céder la place à un de vos grands et euh, également hein, de la même région que vous, euh, Pierre Goudjabi Atepa. Alors, euh, comme on le dit chez nous, comme on l'appelle de manière fraternelle à Pierrot. Alors, certaines sources disent que vous êtes l'un des artisans de tout ce qui s'est passé avant l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, c'est fait. Le président du Conseil constitutionnel lui a donné des conseils qu'il semble euh, considérer comme étant les meilleurs. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui au président de la République du Sénégal, le cinquième, que nous avons connu Je voudrais d'abord le féliciter, mais surtout féliciter le peuple sénégalais qui a montré et démontré encore une fois sa maturité. Je voudrais prendre, euh, saisir cette occasion pour dire, surtout à la jeunesse, d'être patient. Les choses ne pourront pas changer du jour au lendemain. Ça prendra du temps, du travail et de la patience. Je sais que les attentes sont énormes, mais par la grâce de Dieu, avec l'aide de chacun, je suis sûr que le président Diomaye Faye sera un très grand président de la République. J'en ai la conviction, compte tenu de l'entourage qu'il a et compte tenu également de cette clameur nationale qui, je suis sûr, va l'accompagner pour qu'il nous mène vers le développement. Encore une fois, je lance un appel pour que nous soyons tous très patients. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous parlez de patience mais ben, je veux dire que les choses ne changeront pas. Il n'y aura pas, d'état de grâce euh, Ou bien vous voulez. je veux simplement dire que les choses ne peuvent pas changer radicalement du jour au lendemain. Mhm. Il nous faudra nous armer de patience et surtout nous remettre au travail. Nous remettre au travail. Parce que pendant trop longtemps, nous avons laissé la place à la politique, pour ne pas dire à la politique politicienne. Maintenant, c'est la politique du développement et le travail. Je lance un appel pour que tous les Sénégalais se remettent au travail. Alors, vous avez entendu le président prendre des engagements dans son discours. Quelle est la partie qui vous semble la plus rassurante quant au projet dont on parle, le projet de PASTEF Moi, la chose, la plus importante pour moi, c'est d'abord la cohésion nationale. Je crois que c'est un des objectifs premiers du président de la République. La cohésion, la cohésion nationale et le travail. Le travail, encore le travail. Je pense que c'est ce qui y a de plus important. Sortir notre pays de la pauvreté. Et c'est possible. Mais encore une fois, quand je demande à ce qu'on soit patient, c'est que sortir de la pauvreté signifie bien, bien analyser la situation et lancer des grands, grands, grands projets structurants qui prennent du temps et c'est pour cela que je dis que les choses ne changeront pas du jour au lendemain. En tout cas, félicitations au peuple sénégalais qui a démontré de la euh, d'une manière extraordinaire euh, que c'est un peuple mature qui sait voter, qui sait voter utile. Eh en tout cas, encore une fois, toutes nos félicitations à tous et bien sûr à Pros qui a su. Pros, ça veut dire. Pros, euh, c'est le président <laughs> Sonko oui. Euh, qui a fait pratiquement don de soi par conviction, parce que, comme il l'a dit, le projet, c'est pas une personne. Le projet, c'est le projet. Et nous allons tous être derrière le président John Faye pour que ce soit un projet réussi et prenez ça d'un architecte. Bien sûr. Prost, donc, président Ousmane Sonko, pour, faire court. Et euh, aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye, on peut dire hein, que euh, voilà, le Diola a balisé le chemin pour le CRR. Et voilà, l'image est là, c'est le Sénégal, là, c'est ce nouveau Sénégal que, euh, dont vous rêviez, hein, Charles VI. Euh, et beaucoup ont vu justement ce projet se réaliser. Vous faites partie de ce projet C'est un projet national un projet qui est aujourd'hui porté par euh, le président de la République élu, que nous félicitons vivement, M. Bassirou Diomaye Diakhar Comme il a dit, c'est un projet destiné aux Sénégalais. C'est un projet qui est destiné à apporter l'espérance aux Sénégalais, euh, l'espoir, l'amélioration des conditions de vie, euh, une justice indépendante, l'équité, mais aussi et surtout est vraiment un relèvement conséquent du niveau de vie. Donc c'est un projet qui vient de se réaliser après des années de difficultés, de turbulences et péripéties. Mais nous devons remercier toutes ces institutions euh, qui se sont levées comme un seul homme euh, pour permettre à la République sénégale de rester debout. Mais aussi toutes ces populations euh, qui ont accompagné le projet, ces populations qui ont été meurtries, qui ont été victimes parfois de sévices, et qui sont restés debout. Les leaders également, vraiment, de cette coalition, à commencer par Ousmane Sonko, euh, qui a été le porteur et que final, comme vous avez vu, a passé le flambeau à Bassir Diomaye et Diakhar euh, Tous ces leaders politiques qui sont là aujourd'hui euh, sont également les porteurs de ce projet. Je vous remercie. On va dire merci à Charles VI d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons prendre d'autres invités un, visage que je, que je reconnais, mais je vais devoir vous demander votre nom et de vous présenter au Sénégalais. Maître Abdoulaye Tine, euh, avocat et président du parti Union sociale libérale. Alors, c'est un parti qui a accompagné euh, Bassirou Diomaye dans sa campagne électorale, sa candidature pour être président. Aujourd'hui, le rêve de toute une frange de la population s'est réalisé. Quels sont les sentiments qui vous habitent en ce moment précis euh, Le sentiment qui nous habite, euh, c'est le sentiment du devoir accompli, du devoir en tout cas de lutter euh, sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, pour une refondation des institutions, mais effectivement aussi pour un décollage économique du Sénégal. Et je pense que je l'ai accompagné pendant la campagne électorale. Nous avons traversé des localités jour et nuit et nous avons vu cet immense élan d'espoir, en tout cas, qui est né au niveau surtout de la jeunesse sénégalaise en quête d'emploi, mais surtout euh, ces masses de populations sénégalaises euh, de classe moyenne qui sont en quête, en tout cas, de mieux vivre. Et je pense qu'il est de notre mission et de notre responsabilité désormais de concrétiser cela. Bien sûr, vous êtes en direct sur la RT. Tout à l'heure, Pierre Goudiabé pas lancé un message pour dire aux Sénégalais d'être patients, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir donner du temps à l'actuel président de la République, un an, deux ans, parce que c'est un mandat de cinq ans, pour euh, réaliser justement ses ambitions du peuple sénégalais. Forcément, vous savez, dans la vie, il n'y a rien de durable sans patience. Euh, même si on fait une métaphore, on ne se marie pas, euh, euh, le même jour et on n'enfante pas. Il faut au moins minimum 9, ans, euh, mois plutôt. C'est pour vous dire qu'il y aura un processus de maturation. Mais en dehors de cela, n'oubliez pas aussi que la population sénégalaise aujourd'hui est dans une situation très difficile. Et je pense que ce qu'ils attendent des jours à venir et des semaines à venir du président Diomaye, c'est de poser des actes concrets qui vont euh, impacter directement euh, le quotidien des Sénégalais. Et je pense que de par sa formation euh, de juriste, mais surtout d'inspecteur des impôts, il sait aujourd'hui quels sont les leviers sur lesquels il faut jouer pour en tout cas impacter ne serait-ce que les conditions de vie, surtout la sûreté de la vie qui est aujourd'hui euh, la préoccupation marquante et première des Sénégalais. Et je pense effectivement à la fois, euh, il y a la durabilité parce qu'il y a des questions comme euh, l'emploi, comme l'éducation, comme la santé. Ça va nécessiter forcément des années et des années de labeur. Mais effectivement, à côté de cela, il y a des mesures concrètes qui seront posées dans les jours à venir et dans les semaines à venir pour déjà soulager le quotidien des Sénégalais. Maître Tine si wolof quand ma bëggoon kàddu yi fi yëkkati yëpp ñu de l'eau, le président Bassirou a Faye l'élection. élection Pierre été Atepa ñu ràññee aussi le processus de la négociation Nous ne dégg nañ ko est-ce que li muy wax bay ñu dal am tuuti patience mais président mu doxal pour que Sénégal gagne a jëm waaw euh, loolu dëgg bu wër péng la parce que àdduna moom dara xëyul sotti effectivement day soog a ñëw euh, ci campagne bi accompagné naa ko ñu ànd ci ay localité yu bëri li ma ci gënoon a yéem moom mooy fépp fu ñu dem population bi day génn am yaakaar yaakaar judduwaat et surtout yaakaar boobu dañu ko gis ci mobilisation wu jeunesse yi mais loo gis rek dafa am yoon euh, nit euh, du xey tay jël jabar tay am euh, rek au moins dana am juróom-ñeenti weer yi nga am na le temps au temps problème yi mom moy mbirum éducation loolu mënoo xey rek régler ko muy mbirum santé bi da mi nga xamné processus la mais aussi am na yi nga xamné tay tey euh, mën na ci dox en tout cas ay djégo ci fan yi di ñëw ci semaine yi di ñëw ba nga xamné en tout cas bu ko tegee rek sénégalais yi dañ ci gis sen bop parce que buñu Fatini aussi c'est un président qui a été élu dans un contexte particulier et de renaissance de l'espoir et que Yalna na bu yaakaar euh, tas et que tay lu ñuy xaar ci moom mom moy mu ay jéego yi nga xam ne en tout cas dana impacté euh, dëkkuwaayu sénégalais yi dana impacté euh, conditions yi nga xam ne moom la sénégalais yi di dund ba ñu mën ci gis seen bopp ba aussi en tout cas ñu mën a xëmmali ko tuuti parce que sénégalais yi sonn nañ et que loolu la ñuy xaar bon ci tënk en tout cas euh, am na ci ay pàcc yi nga xam ne foog ñu am patience foog ñu muñal ko mais am na pàcc yi nga xam ne en tout cas te moom xam na ko euh, dana ko song ci semaine yi di ñëw bu tegee gouvernement bi nga xam ne moom lay préparé. jërëjëf dañuy jël soxna si au moins ñu am benn jigéen après ñu doog a ñëw si ñu góor ñi acca euh, kii moom jarul ma leen koy présenté dama koy bañ bàyyi rek dama koy bàyyi mu mu def lu mu mën acca yow xam nga xam nga du ma la présenté da ngay da ngay fent mbir mi yaa ko sombi yaa koy naan acca salaamaaleykum waxal ma dégg <laughs> maa leen di nuyu loo waxoon ah loo waxoon waxal ñu dégg fii doo fi wax leneen avant loolu acca lan laa waxoon xamoo la wax fàttali ma ko ana wéy bi eh? <laughs> ana wéy bi Diomaye <laughs> président ah suis ah, suñu président te yàlla def nako ko. bismillah. kontaan alors tu ni yéen naka ngeen accueillir élection bi. ah ren avec euh, beaucoup de détermination. Hmm. parce que néna naa Queen tay ren ci affaire yi avec sa casquette d'artiste mais en tant que leader j'ai été alliée et membre signataire de la charte euh, membre de la coalition Diomaye Président te tey nag damay ñëw avec beaucoup de fierté parce que xam nga liggéey Yalla may la ndam dafa neex et nous avons sillonné tout le Sénégal de Sénégal en profondeur avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xam nañ nak euh, les mots de la société xam nañ jeunesse bi lu ñuy xaar xam nañ li ñëpp bëgg donc di ñaan rek euh, yàlla euh,

seen xel dal na. waaw suñu xel dal na te xam nga xam nga boo liggéeyee yàlla may la ndam dangay kontaan te ñun nag loolu moo ñu daal <laughs> dañu liggéey yàlla may ñu ndam ñu am ndam la seet wicc bu seet daal na nag yan bi oyof ci moom seet du guye guy guye guy ndax suñu président xale la te mën na. waaw euh. xale la te mën na. ah ca bopp lan la wéy bi wax. ah bon. dugg Dugu waa dugg way de dugg dugg waagaan ànd ak yéen waagaan joomay sunu yaakaar njog naan sama merci Gundiz njuma koor sa maam surtout njuma koor bi loolu lañ ko dàkkal jërëjëf merci Malik euh, Malick euh, et Serigne Gueye job qui se rapproche euh, allez messieurs rapidement euh, Maodo Malick vous avez démissionné de vos postes électifs et, et après vous restez dans le dialogue. Vous êtes un fervent partisan du dialogue. Mm. Aujourd'hui, quel est le message qui retentit le plus au Sénégal selon vous Écoutez, euh, d'abord, il faut féliciter le président élu, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour sa brillante élection, mais saluer surtout son, discours fondateur. Aujourd'hui, euh, j'ai écouté euh, religieusement le discours du président élu ça a un discours rassembleur, un discours fondateur qui met en exergue l'aspect espoir des Sénégalais par rapport à ce qui vient de se passer. Et saluer aussi toutes les initiatives qui ont été prises par le gouvernement sortant pour un processus électoral apaisé, comme l'a dit euh, le président du Conseil constitutionnel. Mais moi, en tant qu'acteur euh, de la médiation, ce qui nous satisfait le plus, c'est au moins que les acteurs de la vie politique sénégalaise puissent comprendre, que la démocratie, que le dialogue et la concertation sont consubstantiels à la démocratie. On le dit, on le répète, dialoguer, ce n'est pas se compromettre. Dialoguer, ce n'est pas s'entancher. Dialoguer, ce n'est pas dealer sur le dos du peuple. Dialoguer, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée, intelligente et civilisée, mais dans la, vérité. Et aujourd'hui, euh, nous estimons que le Sénégal ouvre une ère qui va euh, s'accentuer autour de la réconciliation nationale au cours de l'intérêt général, mais autour également de faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans ce que nous avons de plus beau, parce que nous existons, parce que le Sénégal existe. Alors si on fait rapidement, Maudo Malik est-ce que Missal Sindaouni, déjà, parce que c'est le plus jeune président que le Sénégal ait connu non, moi je dis c'est le plus jeune président élu d'Afrique. Je ne parle pas de ce qui. est ñi nga que pouvoir par raccourci mais dem ci élection ñu voté nga gagné moy président bi gën a néew ci Afrique loolu signal la benen élément bi moy mu jógee ci euh fiñuy waxee kawga ñu wane ni lenn néegu baadoolu day nuro ba ci gayet ga li dañu bëgg wax ni yalla moy joxe moy xañee et je pense que wane nako mais dañ koy féliciter diko ñaanal man discours bi lay déglu mais discours tay bi discours bu dal xel la discours bu wan ni que urgence yi war nañ ko régler dañuy rafetlu aussi gouvernement sortant ni ñu def

tey Sénégal lan la ñu war si li ñu dégg fii li ñu fi gis. Euh, tey waa Sénégal dañu war sant yàlla sunu borom ndaxte gis nañu ne jàmm ak salaam moo am Sénégal discours président conseil constitutionnel dafa nekk discours bu am solo discours bu nga xamante ne dafa retracé li nga xamante ne fi am yëpp delloo njukkal ñu mu war a delloo njukkal ñëpp waaye askanu Sénégal bi nga xamante dañu am gëm-gëm. si walum vote askanu Sénégal gëm nañu ne sen vote mën na changer Sénégal askanu Sénégal gëm nañu ne ku len bay ñu voter dëkk bi jàmm ak salam rek moo fi am donc loolu lañ ci jàngat di ñaan yalla suñu borom lu xew Sénégal law Afrique ndax ndaxte ñu fi teew ñëpp di chef d'état suñu gisee peuple sénégalais say suñu waxee waxu démocratie ñu am contentement ñu yaatal ko dañuy xam ne ah peuple kat amna solo si askan ndaxte peuple le bëgg conseil constitutionnel le le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci waxam ba Sénégal donc nous ñaan le président Bassirou Diomaye Faye am mu nekk ndamu askan si développement si walu économie ak si lepp li nga est-ce que ndaw ñi war leen euh, xamal ni mbir du du rek soti est-ce que vous dir diir bu ñu war a mën yenn mbir yi. waaw loolu lu essentiel xamna dañu am ben dialogue entre le président de la République et les jeunes mu am langage de vérité parce que je pense que jeunes yi war nañu comprendre né le processus la dara du xey soti président de la République dina jël fonction tay waye pa yu muy njëkk a

Nous devons donner tout ce que nous avons en énergie, en compétences, en connaissances pour que le Sénégal puisse devenir un grand pays. Mais cela peut-être, ce n'est pas nous qui sommes en construction qui allons en bénéficier. Peut-être ce sont les générations futures qui vont en bénéficier. Et il est important de le savoir, parce que si nous luttons juste pour de la jouissance nous-mêmes, cela n'a plus de sens. Et dès demain, il y aura encore des troubles. Sur ces images, nous voyons le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec euh, le chef major euh, général des armées, le gouverneur du palais. Et euh, ils vont donc sans doute l'accompagner pour aller du Sénégal qui retentit pour la première fois pour le président qui va être accompagné par la musique principale des forces armées. Monsieur Diallo, merci, merci, merci, merci, merci. Victor Marcel Bougatis, parachutiste, commandant la compagnie de la Avant Avancez, monsieur le président. Voilà. Serengay Diop et monsieur Markhan Cham, président président du Parti conservateur du Sénégal. Alors, rapidement, avant qu'on rende l'antenne, messieurs, euh, c'est quoi le sentiment qui vous habite C'est la question la plus simple de ce jour. Mais écoutez, doyen d'abord, mais... Savigny Diop, euh, maire de Sandiara, allez. Merci, merci beaucoup Ibrahima. Disons qu'on est à la veille euh, de grands changements Ibrahima. Le sentiment, le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de, fierté euh, d'une page tournée et justement l'espoir d'une nouvelle société. Une société d'abord plus juste, une société plus tournée vers le développement, une société plus tournée vers les questions économiques parce que finalement, euh, cette victoire euh, de Bassirou Diomaye Faye, appuyée par tout le peuple sénégalais, est un signal fort que l'heure du changement a sonné dans notre pays. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est à nous maintenant de l'appuyer parce que nous avons pris maintenant euh, le, pouvoir. Euh, les, Sénégalais ont parlé, les Sénégalais se sont exprimés. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est euh, rétablir la justice pour vivre un Sénégal juste. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi rétablir un Sénégal pour l'égalité des chances, pour que ces milliers de jeunes qui vont en Europe, qui vont émigrer, qui prennent des bateaux pour aller justement mourir au, qui ont des diplômes, qui, ont, des diplômes, voilà. Alors ces gens, qui n'ont pas de formation professionnelle, on les garde dans notre pays. ce qu'on a essayé de, les grands défauts aussi, c'est les questions purement industrielles, Ibrahim. Les solutions en réalité à ces problèmes, c'est des, questions industrielles, des questions agricoles, des questions de développement économique, tout simplement. Et je crois qu'à la lumière du, programme du président Bassiri Diomaye, on voit bien que, justement, ces questions seront les questions donc prioritaires, aussi bien l'agriculture, l'industrialisation, la pêche, mais surtout les questions de souveraineté. Le Sénégal doit maintenant s'occuper d'abord en priorité de ses propres ressources, s'occuper de son nom de son phosphate. Et je crois que ça, c'est un signal fort. On ne peut pas se développer tant que le pays n'est pas propriétaire, euh, n'a pas en, main justement ses ressources naturelles et, ses ressources humaines. Bien sûr. Un, mot euh, de M. Diallo après Serigne en Wolof et M. Diallo en Wolof avant l'antenne. Oui, euh, M. Cham président du Parti conservateur du Sénégal. Mais effectivement, comme l'a dit Doyen, c'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment vraiment, après un long processus, je pense que l'engagement que les Sénégalais et les Sénégalaises ont eu pendant tout ce temps pour faire la campagne, mais au-delà de ça, l'engagement qu'ils ont autour du leader euh, président Sonko, l'engagement l'on a autour des leaders de la conférence. Euh, C'est désormais officiel. Désormais, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel qui a reçu ce serment. Donc, Maman Moussania, nous sommes tous gisando. Bassirou Diomaye Faye, j'ai officiellement pour nekk Sénégal son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay defna legui mom lolou mom moy intitulé bi leer na nañ ñëpp gis nañu kon ki nga xamné mom modi nouveau président de la république ginaaw bi nga xamé ni fep fu wara jaar jaar na fa lepp lu sarté ak euh, yoon tek ci réew mi jaar na fa ndax nak euh, élection lañ doon wax élection yi amna ñu waron dem aussi voter ji dem nañu melni dal legui ñi ngi ci yoon wi ngir mëna euh, def li nga xamé ni mon moi euh, top, monsieur le président de la république rek léegi fi jëm. légui nak euh, fi mu jëm mooy euh, kërëm gu bess gi li ka ka fay xaar moy ki fi nekkoon njitu rew moy président sortant Macky Sall pour nak dalal ko fi nga xamantene moy palais de la république umu Kalsouma on l'a vu hein désormais Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république du Sénégal. C'est officiel, c'est acté. Il a juré devant le Conseil constitutionnel, comme vous l'avez dit, euh, qui a reçu son serment et, mhm. devant, ses pères aujourd'hui euh, qui ont fait le déplacement pour euh, assister à, cet événement. il reste aujourd'hui, je peux dire que le Conseil constitutionnel, c'est la dernière étape d'un long processus il a supervisé, le Conseil constitutionnel. Et maintenant, il reste une autre étape, c'est-à-dire la passation de, de, de, services, de pouvoir entre lui et son prédécesseur, euh, le président sortant Macky Sall, que nous allons bien sûr suivre. C'est vrai. Donc c'est à suivre dans quelques instants mhm. au Palais de la République où nous allons retrouver euh, Khalisek et Cher Mohamedou Bambagay, euh, professeur, hein, vous l'avez vécu avec nous en direct sur ce plateau, ce jour historique où le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est désormais officiellement le président de la République du Sénégal, il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, devant parterre d'invités, mais également devant le gouvernement et le peuple sénégalais. Vous, en tant qu'historien, vous en avez vécu des prestations de serment. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui un sentiment de fierté et surtout de continuité. Euh, il y a dans le passage du, serment, euh, disons, un changement qui a eu lieu et puis qui a été rétabli. On disait avant, on disait devant Dieu. Mhm. En 76, on a supprimé le devant Dieu. Ensuite, ça a été rétabli à partir de 98-2000. Euh, C'est important de connaître les mots exacts qu'il prononce, à mhm. savoir en tant que président de la République du Sénégal, il accepte de prendre et de, défendre scrupuleusement la charge mhm. du président de la République. Ensuite, de rassembler toutes ses forces mhm. pour défendre l'intégrité du territoire, mhm. et l'indépendance nationale. De respecter comme de faire respecter la loi, la constitution et les lois, et aussi de de ne ménager aucun effort pour le triomphe de l'unité africaine. C'est pourquoi le Sénégal ne peut pas se permettre d'être en difficulté ou en différent avec ses voisins, liés ni mhm. avec aucun autre pays du continent africain. Vu que c'est inscrit même euh, dans la constitution sénégalaise, donc ça, représente quelque chose de très euh, important. Mama Nyoko Degando, euh, mhm. professeur Andina Ayler, lui, am solo ci ki xamantene moy prestation de serment bi bobu première partie deuxième partie bi day amé feulé palais de la République amna sunu ay confrères yu ñu fa togal nak ñom Nous avons ak Cheikh Mohamadou Nous ak président Macky Sall nga xamantene mi ngi xaar ki nga mo partout ci euh, Sénégal lolu dinañ ko ci mm. télévision nationale Mama africaine Mali relation président président dañu mel ni ay ay ay frère gis nga Adama Barrow mu ñëwee dañuy waxtaan mel ni ay ay ay entre sénégalais te loolu nag moom mooy Union africaine te loolu aussi mooy CEDEAO Afrique de l'Ouest nga président commission Union africaine aussi bi mu ñëwee ku ci nekk wane nga te li gën a am solo mooy Union africaine boobu ndax tey dafa mel ni kenn raxuñu sax tey suñu cérémonie bi dafa mel ni gisoo sax ay nit ñu jóge ci yeneen i continent ñëw rax ñu ñu ni neen ñun Afrique rawatina Afrique noire ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Afrique euh, Maghreb bi ñoo waa Maroc marok moom ñëpp xam ne ñu waa Sénégal lañ ndax suñu ay relation ak marok moom dafa particulière ba booy dem Maroc sax bu la neexee doo wut kayit doo wut visa nit ñi def naa deux vols xaw ma quatre vols sax par jour am na yu jóge fii pour dem euh, foofu pour wane rek ni Maroc moom relation yi ñu am ak moom vraiment rafet na Afrique daal tey ji kon euh, moom moo doon dalal doomam muy Bassirou Diomaye Faye te ñëpp ñu ñëw dalal nañu xelam ndax gis naa ci waxtaan wi da ngay gis ñu dalal xelam

solo lool euh, li nga ko waxee moom dafa ñëw fekk nañ ko wi parce que Sénégal tamit loolu ak la am gën nañ ñu si plan international bi euh, professeur mi ngi ko doon wax président de Macky Sall si euh, Union africaine amon na fa liggéey bu am solo bu ko def donc justement dañuy dem fële ci palais de la République fekk ci Cheikh Mouhamadou Bamba Cheikh Bamba bonjour vous êtes en direct du palais de la République avec Khalisek, le président Bassirou Bassirou Diomaye est en route pour vous rejoindre au Palais de la République où l'attend le président Macky Sall. Voilà, euh, merci beaucoup Maria Madrame. Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici, comme vous l'avez dit, au Palais de la République euh, avec le président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, qui est déjà arrivé depuis pratiquement 10h30 en train d'attendre le président nouvellement élu, euh, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye comme vous l'avez vu, qui vient de prêter serment au centre des expositions de Diamniadio. Nous sommes là au Palais de la République avec le cabinet présidentiel, les collaborateurs du président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, qui sont là, les ministres euh, les conseils qui sont là, le cabinet présidentiel, pour vous dire que tout ce monde est là ce matin pour partager ces moments importants avec le chef de l'État, euh, vous le savez, qui a bâti une œuvre immense au niveau euh, du Sénégal. Et je suis en compagnie de Khalisek Sek. Khali, bonjour, tout en honneur d'être avec vous là ce matin. Merci,